waaw asalaamualeykum wa rahmatullah dafa mel ni daam juk laa njëkk a gis de ahlan wa sahlan te dafa mel ni dafa mel léegi heure yi laa laa xewal léegi parce que heure yi na fekk xale yëpp dem tëddi <laughs> na fekk xale yëpp dem tëddee puis nañ mën a waxtaan en en paix sans pour kenn saboté ñu wala kenn dagg euh, suñu waxtaan Alaaji Is Donde sëñ lamin non pas sëñ bi sang bi sang Lamine parce que sëriñ moom baaxul <laughs> macha allah donc di leen ziar bu baax a baax di leen nuyu di leen bëggee ah coach ñëw na sax Aïcha Aïcha ñu ngi lay ziar bu baax a baax Donc, euh, on, comment dirais-je ma xool sax dafa mel ni waaw man dafa mel dama laaloon ay kii de eh, mbooloo dafa jot waaw donc euh, on parlait un peu de par rapport ak xew-xew yi déjà tey moom c'était le 11 septembre donc euh, waroon a dugg ci euh, nu sax ci waxtaan bi donc par rapport à la géopolitique, surtout par rapport à l'islam. Donc, essayez euh, essayer de... Voilà, je pense bien que c'est bon. Et c'est ça. C'est ça, Ziaran Donc, euh, parler un peu du système aujourd'hui, système monde. Tant yep, je un si bouquin qui va traiter de Donc, euh, par rapport à nous, euh, l'islam lan lañu wax ndaxte suñu xolé ci walu l'islam ak ci lu xew ci aduna bi tay di dafa melni am avance par rapport à ce qui se passe ndaxte jullit yi am nañu chance su nous jox ñu ay signes wax ñu ay xew-xew que nous devons essayer d'utiliser et surtout de décoder bu ñu bëggee euh, jouer réellement notre partition dans ce monde actuel dans ce monde moderne donc li xew mooy. Euh, dafa am un fait bi nga xam ne euh, démb rek ñu ko laaj dem dafa am benn euh, émission bu ñu doon def à Louga man ak sëñ Ababacar ak Cheikh Kounta ak sëñ Fallou Lo bu Kër Mbaarik fële ci Louga donc hier j'étais à Louga donc waaye daf ñu wax nañu ndax xalaatuñ ni attentat wu 11 septembre yi ndax nekkul le plus grand complot contre l'islam évidemment je lui ai répondu que non 11 septembre mënul nekk le plus grand complot de l'histoire de l'islam ndaxte islam histoire am yaatu na lool 11 septembre euh, benn point la benn tournant la bi mais xam ne dama jàpp sax ni ba les gens n'ont pas tiré les conséquences de ce qui s'est passé donc 11 euh, septembre moom ni mu dal waa waa États-Unis ni dañoom Aïcha ak ñoom n'ont pas isa Issa donc euh, macha allah eh Matala ñu ngi leen di ziar bu baax a donc, il doit, on doit d'abord créer, euh, attirer l'attention par rapport à ce qu'on appelle euh, ben monde bien une stratégie de choc. La femme, ben dame qui a écrit ce livre-là. Donc, euh, une certaine, euh, comment elle s'appelle Donc, euh, il le livre de stratégie de choc. la dame Klein, voilà, Klein le centre. Donc, elle a essayé de mettre en, en parallèle stratégie de choc pour utiliser en médecine ak euh, li économiste ñuy wooye libéraux di utiliser euh, concernant le libéralisme faut que je l'ai dit et redit je pense très sincèrement que euh, jullit sax mënul wax ne libéral la ndax le courant libéral bu dee dañoo jàpp création ci walu zahir gars yi ba dañoo ni yag na Europe mais elle s'est formalisée en 1776 en 1776 la gars yi la ko formalisé donc ça c'est la dimension économique du courant, n'est-ce pas euh, Dimension économique du courant libéral. Le courant libéral a été d'abord, je vais dire, euh, idéologique, puis philosophique. Après, il a été politique et économique. Actuellement, nous sommes dans sa dimension économique. Nous nous revendiquer. Mais la dimension idéologique et philosophique, si nous avons préparer la liberté de l'homme c'est-à-dire que nit ki euh, waratuñ ko teunk. la loi naturelle faisait que doomu aadama le spirituel euh, mo nekkon ci kaw le matériel et le temporel nekk ci souf. des penseurs ont trouvé que ordre bobu il n'est pas normal et que on devait recréer un nouvel ordre euh, y a nekk États-Unis seen kaw dollars. bi ban ban mot latin lañ ci bind y ya y une phrase latine buñu bind ci kaw dollar bi nga xam euh, phrase bu am solo la avec une date bu ñu bindaa kaw date bi moom 1766 la avec une pyramide détachée ak ben beut soo leen xoolee bu baax baat boobu déjà lu grave la état lu ni États-Unis sen xaalis ni bind si benn inscription qui est latine inscription bobu ñu war ko dem gëstu ji ay origine donc euh, le libéralisme dafa dafa prôner d'abord lu ñu war a doomu Adam, ak lepp luy pas-pas manam lepp luy diiné c'est un monde qui est essentiellement basé sur comme le matériel sur la alal ci liberté le adam, libertarisme le libertarien libertariens ce des courants qui sont affiliés sincèrement le parti socialiste le parti socialiste mu ngi jugee ko c'est c'est SFIO boobu mu ngi mu ngi mu ngi libre penseur, yi depuis l'année 1600 il xam donc il faut comprendre que euh, le libéralisme est un courant bien nga euh, d'accord déjà avec la religion muy benn bu d'accord avec les règles d'ordre religieuse avec les règles d'ordre moral rappelez-vous que Adam Smith bi gars le point de départ avec l'apparition de son livre en 1766 moom chef était professeur de morale avant muy économiste donc libéralisme boobu moi, am une période yu ngand yu mu joué après Adam Smith avec Jean-Baptiste Sey la théorie des débouchés mu dem ba gën a mag, na avec euh, les les enseignements de de de Ricardo David Ricardo yoo le père même de la théorie des avantages comparatifs Adam war a un aadama commerce international c'est un fondement du libéralisme parce que c'est un courant qui prône euh, l'absence de l'État dans la sphère économique maanaam lépp laal koom-koom ak alal état bi waru waru koo moom euh, kenn waru ko mom dafa war am ñenn ñi quand ñoko wara mom diko doxal état bi nek client am lépp tam nek son client waye dañuy prôné tamit ni lepp li nga jumtu kay la buy défar askan wi état bi tam waru ko mom cest dire que warul dugg ci économie bi warul mom dara dañu wara a ubbi frontières ubbi marché pour gars yi mën commercer li moy le fondement du libéralisme vous verrez que pour des états en construction comme dëkk yu mel suñu dëkk yi euh, courant bobu nek courant bu gën kon ci courant yi donc après Ricardo et, ses, et sa théorie sur euh, les les les débouchés le libéralisme di dox di dox di dox ba jamono bu mu gëna a doyewaar muy année 70 dix année 73 treize et cetera avec euh, les théories de de Milton Friedman ci walu alal ci walu xaliss Milton Friedman n'a signé ñëwaat n'a signé ñëwaat après té fi actuellement lu ñu gàllankoor suñu CFA. ak si suñu modèle économique bu ñu développé instant yi dañoo sukkandiku ci ay jàngaleem ak ay gëstoom mais si on bëggoon euh, l'économie américaine commence na sonn en 1973 Il y a eu le premier choc pétrolier choc boobu demal gëstu ji euh, Laurent Eric Laurent a écrit sur ça dit que le choc bomb, c'était pas une pénurie c'était provoqué il n'y avait pas de pénurie donc c'était une entente pour quadrupler le prix du pétrole donc économie boobu ñuy wax libéralisme depuis 1776 presque 2000 il y a eu un choc ak ay crise lañu tek teg lépp li nga xam ne mooy seen développement saa yu demee ba machine bi commencé baissé maanaam régie bi commencé euh, wàcc il a fallu ñu joxaat ko beneen tempo maanaam ñu joxaat ko kattan joxaat ko doole et loolu on l'a fait à travers des des des actes forts ñu wax des thérapies de choc lii ci yaram la tàmbalee feebarloo doomu aadama bi euh, si dugal ko vaccin pour préparer ko à maladie éventuelle bi nga xam dalagu ko sax pour préparer ko ba suñ ñëwee ñu defal ko traitement de choc loolu la gars def dans les économies mais man li ma gën a soxal te mo te mo nekk suñu débat li yëpp introduction que la moy que avant année 2000 donc l'économie américaine était essoufflée L'économie y été essoufflée en 1973, il était essoufflé en 71 déjà avec Nixon il a acc la convertibilité du système de Bretton Woods économie de été essoufflée face à des engagements yu mënul tenir nous créé un problème de acc euh, donc durant toute la guerre froide les États-Unis se sont fait mais guerre froide ba mu année 90 il a fallu chercher un euh, débouché parce que le débouché réel aujourd'hui ce système bii ñu le débouché de ce qu'on appelle la guerre la guerre est très lucrative guerre de femmes xaalis peut-être nous, pays africains yi ñoo savons xamagul donc après 90 donc ba année 2000 l'économie américaine a peiné Didier jéem a parce que la chute du mur de Berlin et tout ce qui s'en est suivi donc euh, le bipolarisme bi nga xam am arrangé américains yi instrumentaliser ay di par par travers les dëkk avec la guerre froide Donc, les jàng nañ ko donc euh, États-Unis montré une possibilité il a fallu. Euh, recréer euh, la chose. Oui, c'est Ibrahim. Ibrahim Sherif, nous les Donc, la crise des années 83. Avant ça, 83, la crise a commencé en 81-82. De juste après euh, début 80. Moi, c'est au Sénégal. Donc, il y avait le président Diouf qui créait ce qu'on appelle le PREF, le plan de redressement économique et financier au Sénégal, avec l'appui de la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, avec le FMI ni ñu ñooy les artisans de ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel lo xamna peut être dañu am temps ñëwaat ci mais année bobu année crise bu ngan la parce que ñi nga ñoy chef ñooy monde bi muy États-Unis muy France muy Angleterre surtout Angleterre Angleterre sooy fàttaliku en 1982 ci la créé euh, la guerre des Malouines bu defon defoon ci Algérie mais Algérie sax c'est Argentine euh, avion yi doon dem attaquer ji guerre Malouine bobu qui a duré 3 3 mois presque am na say avions yoo xam Sénégal fi leen doon ñëw di ravitaillé lolu ñu bari sénégalais xamuñu ko donc euh, Margaret Thatcher avait des problèmes économiques. Le syndicat des mines grève pendant un an, bloqué l'économie euh, de la Grande-Bretagne. Donc il a fallu un nouveau souffle à la Grande-Bretagne. Il tamit day en droite ligne par rapport à ce que nous disons sur l'économie libérale. Chaque fois que nous avons des difficultés, Ronald Reagan, en années 80, Margaret Thatcher, ils ont eu recours à des guerres pour pouvoir stabiliser leur système. Euh, sont des mains en Chili, avec première première fois bu Chicago Boys Friedman euh, l'école de Chicago fa la njëkk am pour mën doxal théorie yu bonne yi ñu doon théorie yooyu Sénégal instant yi naa donc euh, ils ont eu ils ont tout fait pour dindi le président euh, Salvador Allende ils l'ont enlevé pour teg le général Pinochet par coup d'état pour mu appliquer euh, ce qu'on appelle la brique plus de 500 pages hein, les les les Chicago Boys l'ont écrit c'est rapport sur théorie économique pour faire de de thérapie de choc les gouttes de Là, la def def dafa créer bordel de la même chose s'est fait en Argentine ça s'est fait partout donc pour dire que donc la effectivement question bi été posée 1983 elle en fait partie donc avant 2000 donc je voulais dire que l'économie américaine était essoufflée il fallait trouver des débouchés par rapport à ce que Jean-Baptiste Say avait théorisé déjà, qui quelqu'un qui est un auteur libéral. Donc, il fallait avoir d'autres guerres. Mais quand la guerre fait des guerres, koy instrumentaliser, il va falloir assumer ses propres guerres. C'est dans ce contexte-là, c'est en 2000 que le George Bush n'est au pouvoir. Il peut-être brève leçon, brève rappel hein, par rapport à ce qui s'est passé euh, en 2001. Ce qui s'est passé moi, duma suis dans les faits ci World je ne vais pas y revenir parce que vraiment y a eu beaucoup de productions. Eric euh, Laurent déjà il Thierry Messan y a beaucoup d'écrivains, qui ont pu montrer et mettre en œuvre que c'était un complot c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu d'attaque bu bàyyeekoo ci ay quelconque lutte. c'est que il comme li eu la première guerre mondiale avec l'assassinat de Ferdinand archiduc euh, d'Autriche bi xam ne teg fa ay ay papier ay ay ay ay passeport ak bi nga xam ne nekk kii c'est un étudiant nangam moo ko rey pour mettre ñaari dëkk yooyu en guerre loolu tax yàgg na fee am ci àdduna bi la crise de Cuba prétexte bu CIA bëggoon jël te jël benn bateau def benn bomb pour après mën a attaquer Cuba heureusement que ça a été déjoué donc stratégie bi dëkk yi yàgg nañ koo doxal ut lu ñuy wax bouc émissaire li nag en 2001 il fallait un bouc émissaire bouc émissaire bi nag euh, ñoom ils se sont ndax dañoo wax ne euh, Bush dafa ñu commencé à l'axe du mal l'axe du mal ko l'axe du mal c'était l'axe Rome ba les alliés de l'Allemagne Rome Japon ñii la gars yi tuddee l'axe du mal bu Bush n'a fait que dépoussiérer quelque chose bi américain ko am mais nag Bush dafa ñëw ak administration il y avait son secrétaire et bras droit euh, Roosevelt Donald Roosevelt il a travaillé avec Reagan ils ont travaillé dans la guerre froide donc li nga xam ne moo nekkoon le principal euh, comment dirais-je euh, prétexte bu États-Unis amoon moo nekkoon l'empire du mal moo nekkoon URSS mais Bush mi ñëw fekk na URSS jeex na donc waaw macha allah Mohamed Ngom donc il fallait un beneen beneen bouc émissaire bu bees en réalité euh, Bush bu mu ñëwee takk au pouvoir en 2000 2001 mu ñëwee en jan en début d'année la ñëw il a voulu attaquer l'Irak en premier lieu tax parce que depuis 2000 effectivement euh, Mohamed Ngom depuis 2000 Saddam avait avait voulu et avait dit clairement que le dollar que le pétrole est en dollar il va commencer à vendre son pétrole c'est divisible. et stratégiquement les États-Unis ils ont toutes les ventes de pétrole actuellement au monde en dollars et nous nous. Euh, éléments géostratégiques, géopolitiques, pour venir peser sur la politique euh, internationale surtout sur la politique des ressources euh, naturelles donc affront Bobu, Irak défon George Bush bëggoon Jito, Irak parce que l'axe du mal c'était l'Irak c'était l'Iran c'était la Corée du Nord parce que nous, avons des pays qui ont des armes à destruction massive il va falloir les mettre à garrot il faut les désarmer les contraindre à se ranger derrière les puissances nous savons que les puissances. puissance yi lu tax mu Irak directement dans ci Afghanistan peut-être je vous apprends rien mais leen waxee l'Afghanistan, mon premier producteur hashish et héroïne Vous peut-être xam donc le pavot il xam transformé transformer pour faire héroïne 80, en fait 45% de son PIB qui vente héroïne quatre-vingt-dix pour cent de sa production maanaam matière nit yeeg ñëpp sincèrement foofu lay dugg ci wàllu héroïne bi la ak hashish il se trouve que en mille nag les talibans yu nekkoon foofu commencé force seen régime ñoom dañoo commencé ne du ñu bàyyati héroïne dañuy commencé léegi di bàyyi li xam ne daf leen amal njëriñ muy ay lekk en un lañ ko commencé moo tax soo xoolee soo demee xool yi euh, étude bu banque mondiale buy wane. Euh, production wu et ak héroïne bu Afghanistan depuis année 60 60. en 1900 en production bu gën a ndaw ci histoire elle n'a fait que 183 tonnes de d' la bay yeneen dëkk yëpp ba récemment instant yi a ngi à trois et quelques presque mu ngi quatre mille tonnes chaque année la lay bay Bush ne voulait pas du tout que gars yi la production parce que c'est un marché international bu intéressant c'est un marché qui tourne autour de ay milliard de dollars chaque année. Euh, Abou Ndiaga Ami l'Iran, oui, l'Iran détient l'arme nucléaire. L'Iran a une bombe, bombe nucléaire, euh, puissance nucléaire. Même si mu pas gëmloo que ni mon nucléaire c'est juste à des fins euh, énergétiques qu'ils koy utiliser ils ont l'arme nucléaire mais moi je dis pire ça que l'autre. Il ngi wax Iran Moi, je vais parler plus proche tu sais entre parenthèses là, Gambi, euh, c'est bu mu bëggee jug dafa war dem xeexi ci Gambie pour dem désert pour dem dindi fa Yaya Jame. Yaya Jame était craint par tous les pays le Sénégal y compris xam nga pourquoi loolu Jame avait réussi à avoir les valises de Kadhafi valises c'est des valises nucléaires Yaya Jame en avait trois Tous les experts observateurs ils le savent donc euh, soo xoolee visite yi nga xam ne président Aziz jógee na Mauritanie ñëw ba si pour cesser Djamé. c'était pas pour affaire de bàyyi de sauver non il était venu marchander euh, ay valises nucléaires parce que arme nucléaire Là. Condé Alpha Condé et vous me direz que nous sommes sur les frontières. C'est nos premiers pays limitrophes Nous sommes sont allés marchander la valise nucléaire que que avait parce que Djamé allait tomber Nous savons ne que avait allait tomber Même si il le savait li c'était de négocier et de voir si une circonstances Là, demi donc c'était c'était loolu moo nekkoon yéene wu donc aujourd'hui les trois valises yu Yaya Jammeh ils se sont évaporées le Gambi. de deux choses l'une soit Aziz yor na ñaar yi est yor wala Aziz est na trois yëpp Condé ci mais obligatoirement mu ngi seen diggante ñoom et c'est en termes de sécurité je vous ai promis un live sur la sécurité live live bu am parce que y a des enjeux sécuritaires yoo qui ne gis naa Sénégalais yu bëri donc yoo xam ñun nous vivons dans un dans une benn zone bi yoo entre Mauritanie et Guinée C'est pas pour attirer fitna ni ay deuk limitrophes lañu nous sommes ay frères dañoo yag deuk te dara waruñoo euh, instrumentaliser waye amna lu xew suñu diggante te loolu il faut tam ñu reconnaître ko amna lu xew suñu diggante am ñuy xolé sénégalais dans la sous-région li c'est un fait sénégalais ñu ngi koy xoolee suñu pays limitrophes yëpp sincèrement bëgguñu sénégalais yi et loolu war nañu ko rechercher suñu président yi pourquoi bëgguñu ba dañuy def ay défilé militaire sax fii Sénégal des suñu pays limitrophes yi du ñëw ñuy invité euh, ay jàmbur yu jóge ci yeneen dëkk ci àdduna bi ñuy concourir à des postes ci Union africaine wala ci dans le monde suñu premier voisin ne vote pas pour nous lii war nañ ko gëstu bu baax a baax jéem a xool lan moo ko sabab ak naka lañ koy saafarawee ndax ñu dëkkandoo ñu dëkkandoo euh, amuñu droit bañ a bañ a bañ bañ nekk en de très bons termes une valise nucléaire c'est quelqu'un bi nga xam ne am maanaam euh, nucléaire moom euh, dafa am ñu am ñuy wax ay tech nucléaire maanaam am ay missiles yi xam ne nucléaire la missiles yooyu armada bu sophistiqué la ak ay ay dispositif bu koy lancé parce que nucléaire dafa fragile te dafa am lu bëri bëri lu si nekk donc missiles yooyu nekkul ñëpp mën a am mbir yi non xanaa dama ne Mali ko Mali ma Macky est un con moom bi n'a rien compris moom problème problème problème pour a Baro euh, Baro c'est un con Baro c'est un con bu Baro c'est pas un président bu sincèrement euh, stratégie posture si wàllu ci wàllu Baro vraiment pas à la hauteur donc Macky n'a pas eu le Sénégal jëlul valise te chaque fois yàgg naa ko wax nee naa ñun Sénégal dafa am devoir laa wax par rapport ak fi ñu jëm dafa am devoir de rechercher une arme nucléaire peut-être ñu bëri dañu d'accord avec man j'ai mes raisons euh, man dama gis ni la meilleure manière de d'être dissuasif par rapport au conflit c'est d'être une puissance nucléaire xool leen bu baax yi may wax ci les pays yi nga xam c'est des pays c'est des forces nucléaires kenn est l'attaque? attaqué kenn xeexul ak coolaa bër rek dañuy waxante des fois y a des sanctions qui sont là euh, sanctions yi sont purement économiques mais entreprendre projet wu ne kii damay xeex moom dama koy dóor sincèrement ils le font pas Afghanistan bu une puissance nucléaire Bush du ko attaquer. Irak bu une puissance nucléaire euh, Bush du attaquer, xa Saddam euh, Corée nga xam une puissance nucléaire la boobu ba léegi si axe du mal la bokkoon ba léegi attaqué ko Iran puissance nucléaire on moom tam ci du mal la bokkoon tout comme l'Irak ba léegi au wuñu ko n'est-ce pas Russie xalaatuñ ko attaqué actuellement a joué un rôle de ñu joué yëpp ci lu bëree donc euh, puissance nucléaire da fay garantir la non agression des pays nucléaires parce que ni en cas de guerre nucléaire entre deux pays qui force nucléaire les dégâts seront incommensurables donc meilleure manière pour dissuader loolu donc euh, wax yalla euh moy moy mbir mom. ñun. Euh, dañoo am lu gën a garaaw euh, lu ñu mën defaree puissant arme nucléaire boobu fii au Sénégal vous savez que euh, y a ce qu'on appelle l'uranium uranium boobu ñun on avait fait benn séminaire sax ci wàllu boobu pour xam comment la ñu war a doter Sénégal puissance nucléaire lii moom on y on y on y on y réfléchissait donc euh, y a il y a un matériau bi nga xam ne. Il gën extraordinaire uranium L'uranium uranium di en termes de réactivité li muy def en termes de puissance nucléaire dafa am lu le thorium le thorium symbole chimique TH il est 200 fois plus extraordinaire que l'uranium di ñun Sénégal dañ ko am donc euh, et ça c'est sama le grand Abdou donc euh, waaw euh, ñaar yi dama ils vont de pair pourquoi ils vont de pair y a de ces besoins qui sont primaires qu'on doit régler c'est une c'est totalement vrai pour les régler euh, bi il faut c'est une question juste de souveraineté il faut avoir sa souveraineté la souveraineté commence d'abord par une souveraineté intellectuelle avant d'être une souveraineté alimentaire et économique et monétaire une souveraineté culturelle donc euh, c'est un défi pour défendre le développement damay à chaque fois l'exemple de l'Europe l'Europe d'après-guerre avec le plan Marshall on n'a pas besoin de 10 ans pour tabac d'eux. sincèrement on n'a pas besoin Quel kuy ait ay plan économique un euh, modèle de contrat chef un modèle où, je sais pas modèle euh, dans 30 ans dans 50 ans donc euh, c'est parce que de temps, il ne travaille pas pour le développement donc mbir moi, régler les problèmes de base ça va lek, madame, li lek. lekk que développement mu ngi est ci am li ngay lek. mu ngi tàmbali un réellement ci mën a tu mën utiliser ça a ça besoin D'abord, un exemple bu ndaw où exemple Mossadegh Mohamed Mossadegh donc euh, fële ci Iran pourquoi États-Unis euh, avec euh, Roosevelt Roosevelt était un agent un agent de la CIA pourquoi États-Unis dindi Mossadegh en Iran Il rek la def li sa faute il est temps aujourd'hui que nous l'Iran que nous sachions nous baril de pétrole qui gagne chaque jour un baril de pétrole gagne sur le sol muy il faut nous renégocier ce qu'on détient ce que nous avons dans notre propre pétrole les américains l'ont balayé la même chose s'est fait en Équateur elle s'est fait au Guatemala elle s'est fait en Argentine donc partout des dirigeants ont osé dire que me ressource ça revenir et on les a enlevés donc euh, un pays qui prétend wala qui aspire à jouir pleinement et entièrement exclusivement de ses ressources pays la première chose pour def sécuriser euh, l'exploitation la production et surtout euh, la jouissance de ses propres ressources et là, su amul les enjeux sécuritaires sincèrement du ko mën du def se doter d'une force dissuasive reste obligatoire pour un pays qui compte être dans le forum des des superpuissances et donc je me dis Sénégal le superpuissance de la avant horizon 2100 c'est une puissance mondiale la Sénégal Sénégal am des possibilité yi am ressource ressources humaines une ressource matérielle, ressources matérielles ressource stratégique, des ressources stratégiques naturelle. ressources naturelles sincèrement je suis mën a entraver Sénégal a évoluer parce que le Sénégal en fin de compte Sénégal c'est quoi c'est même pas 15 millions d'habitants Mais il y a les pays villes Si vous ay des documents de Chine. Il y a yenn collectif villes ville bi qui fait 12 millions 13 millions d'habitants des villes qui font 15 millions d'habitants donc euh, pays sincèrement sincèrement méttiwul Le pays bu yomb défar la donc sank rek man kay koy euh ak euh, un ami may wax mu may jox exemple euh, comment dirais-je Rwanda ma ko Rwanda n'est pas un pays bi est très bien. ñu tané Rwanda wuñu en termes de PIB le Rwanda n'a pas un PIB supérieur à celui du Sénégal le Sénégal est à 14,8 14 milliards de PIB le Rwanda est loin et derrière nous en matière de PIB par habitant le Sénégal est très loin devant le Rwanda le dernier rapport en 2017 qui qui avait euh, listé ce qu'on appelle les PMA les pays les moins avancés le Rwanda le PMA la Sénégal donc économiquement sincèrement je n'envie pas le le Rwanda wax Rwanda Sénégal Sénégal ko gën mais on envie envier Botswana par exemple qui est arrivé à s'extraire à s'extirper des pays les moins avancés donc pour man euh, c'est un point bu important bi xamé euh, ne suñu une analyse économique war ñu ko bayyi xel n'est-ce pas donc euh, développement donc nekkul lu lu jaabul surtout pour le Sénégal sincèrement Développer ko wax dëgg yàlla euh, jaabul li ñuy wax yëpp ay abracadabra la et c'est pas vraiment euh, doit savoir que nous avons avoir les des informations classées secret défense qui permettent de le. waaw Mouhamed Ngom ah gis naa débat, débat, dafa am débat débat ci y débat mon professeur et directeur Abdou Ndiaye c'est mon directeur Qui kii moom sama sama la wax donc euh, je vois fii ñoom Masek les les grands experts les financiers qui sont là donc euh, la cette guerre froide-là, elle n'a pas changé. Mais ça me permet de revenir sur ce sujet il je parenthèse par rapport au nucléaire. Euh, nous, en moins de 5 ans, nous pouvons mettre en place. Et le problème de stratégie, là. Bon, la France, je vais exemple France. Que France, euh, il y a une politique étrangère que la France poursuit. Il y a la SDES e qui travaille dans cela. Il y a la sécurité intérieure qui travaille dans cela. Il y a la, la, la division des affaires étrangères qui, qui travaille qui comment sécuriser les biens de la France sécuriser les biens du Sénégal euh, et on doit être à l'avance tu sais prospective manquer manqué dans déjà dans la conception des politiques publiques dans dans dans l'élaboration des plans et le plus souvent qui peinent à avoir Une harmonie et une cohésion surtout une cohérence donc en 2001 il a fallu rechercher des débouchés euh, pour l'économie américaine qui, commençait à, être asphyxié. L'Irak a été d'abord la première cible, mais d'un côté, mettre un stand-by pour régler le cas Afghanistan qui était lié à l'héroïne et euh, à la chiche. Donc, euh, le plan avec le Wall Street Center, avec le Pentagone, qui, est en yalla de se sank xam complot c'est c'est les États-Unis qui a qui l'a fait avec des services arabes donc fofu nak la ñëwé si lu am solo muy islam ak géopolitique bi xam la géopolitique, c'est wax que ne la bëgg islam vous vous savez sans doute que euh, les États-Unis euh, dañoo am accord ak Arabie Saoudite accord am ak Arabie Saoudite euh, les États-Unis chaque 60 ans 60 ans bi mujj bi rek moy bu 2015 ils ont signé waat accord l'accord avait été signé depuis 1945 par Roosevelt donc signé ko avec l'émirat arabe les les saoudiens leen fay fait euh, combien 7 euh, millions de livres la Ben pour placer ko mu en Arabie Saoudite donc c'était les États-Unis qui ont financé l'Arabie Saoudite en contrepartie les les saoudiens se sont engagés C'est une défense ni États-Unis mais surtout surtout la politique énergétique waxul pétrole mais la politique énergétique de l'Arabie Saoudite il entre les états unis Ça ça signifie quoi la production annuelle ñaata la Arabie de faire chaque année euh, pétrole américains n'y Les pas décidé ñaata le baril de pétrole saoudien américains ont décidé sur quel moyen lañ koy Les américains ont décidé donc il faut ñu bàyyi xel linkage entre États-Unis et Arabie Saoudite et surtout Israël ndax Israël les États-Unis sont des alliés de longue date Nous, islam nañu la puissance mondiale si Grande-Bretagne la ko jaar deb États-Unis bu les États-Unis si Israël lay dem li mom xamna benen débat lañ si ñëw après mais nañ xamni le royaume saoudien est un allié et pas des moindres est un grand allié de de de de de Israël et un grand allié des États-Unis ak de l'ensemble des alliés des États-Unis à savoir la Grande-Bretagne à savoir la France parce que nous avons la triple entente donc mbiri il faut ñu xam déjà nous avons une configuration géopolitique difficile à décoder en face il y a une puissance qui est là qui est l'Iran jamono bi guerre économique avec États-Unis l'Iran est avec avec elle euh, nous euh, la Syrie la Syrie est un allié de l'Iran à travers le schisme bi nga xam la l'Iran est le bastion de la Shia La Shia bu donc Assad Bachar Assad Bachar est un chiite donc euh, c'est un chiite donc euh, Mohamed ak sont des chiites en Irak actuellement le régime le le leader actuellement il est chiite donc il y a un axe Iran Syrie Irak ak Russie URSS il y a des tamit qui font un bloc c'est des alliés ils sont en ils sont en échange ils sont ils ont des accords réciproques ils ont des accords de défense ils ont des accords économiques entre les deux il y a la Chine qui est exactement aujourd'hui l'ennemi des États-Unis mais c'est un ennemi ami cette Chine-là est beaucoup plus proche du bloc Iran Union soviétique Irak Syrie n'est-ce pas donc aujourd'hui dans l'Orient li ñuy wax l'Orient l'Orient bi daf ma soxal trop parce que ñun yonent bi saa suñu jàngal dañ koy wax démb avec euh, notre sax mu ngi tudd Hamadine mooy ki ñu dalaloon démb maa ngi koy nuyuwaale bu baax a baax il nous a invité à une émission deux heures de temps d'horloge bi xam ne on parlait de la franc-maçonnerie ak de stratégie surtout ici au Sénégal mu wax ak man boo wax ak man ci mode bi ne moom mode bi yéen est-ce que vous êtes assez outillé pour xeex franc-maçon yi parce que la mode est là ma ne ko nag ñun la mode bettuñu ndax ñu dañoo ànd ak benn yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa ñu prévenir à l'avance lan la ñu wax dafa jox ay signes signes yooyu on doit les décoder intelligiblement et intellectuellement muy lan ak lan nee nañu aaxiru zaman mooy jamono bi nga xam ne góor na solu comme jigéen jigéen na solu comme góor jamono bi wax dëgg yàlla lii moom soxla lu nekk expert loo nekk boroom xam-xam pour mën a seetlu ni ko góor jamono bii dina sol di nga xool góor yaakaar ni jigéen la di nga ñëw ba jib jigéen te doo xamoon ne kii góor la te lii yëpp lu koy dëggal ne na naaj bi dina jugee fi mu doon tëddee di tëddee fi mu doon jugee donc lii c'est des signes apocalyptiques yoo xam ne lii moom dama koy beral loxo sax def ko benn live parce que la sortie de Dajjal yu wax le faux messie mooy antichrist euh, la la venue de Insa ibn Mariam yéen ci yàlla Insa islam nu muy ñëwaatee génn ku ñuy wax al imaamul mahdi génn lu ñuy wax yaajuuj ak maajuuj mooy Gog et Magog mooy ces bêtes là yi xam ne ñu war a génn de Jérusalem ñuy wax ak daaba la bête marquée bi xam ne la Bible nee nañ koy marqué 666 loolu yëpp euh, lii ay mbir la les phénomènes sismiques qu'il doit y avoir à la Mecque à Médine à l'Orient euh, la grande fumée qui doit se dégager li am koy defal laay spécial axiru zaman pour ñu mën a comprendre li xew jamono ji ndax bëri na actuellement li xew li xam ne war nañu koo bàyyi xel mais aujourd'hui il y a une tendance qui se dessine et Sénégal obligatoirement mu dans la sauce lan la États-Unis Israël Arabie saoudite ak pays alliés Qatar les pays alliés ce sont des pays qui sont sous la coupe de l'Occident Égypte actuellement la Libye a été reconfigurée beaucoup de pays qui ont mbir mi pays yu ak dëkk yelwaankat yi les états mendiants laa leen wooyee ñun ñii ñëpp nga xam ne dañuy wër di taataan di sàkku ndimbal dëkk yëpp ils sont terminés par rapport à ces deux blocs ndax mënoo nekkandoo ami entre avec ces deux blocs donc nous traitons avec la Chine euh, nous traitons avec euh, les États-Unis ak le bloc Union européenne maanaam dëkku européen yi donc lii yëpp daf ñuy daf ñuy poser un problème bu intéressant bi nga xam ne dañ ko war a dañ ko war a jéem a lijjanti yàggul noonu seetlu ngeen ni. Il y a eu un problème diplomatique c'est n'est pas un problème mais d'ailleurs, comment la diplomatie sénégalaise est est molle c'est une diplomatie elle est suiviste dafa un problème diplomatique bu Sénégal a rappelé l'ambassadeur. parce que Arabie Saoudite dafa rappelé l'ambassadeur. ambassadeur elle et lii suivisme bi dafa am lu muy Macky le président Macky Sall je l'ai dit et redit sur les problèmes de sécurité nationale. Le Sénégal a signé des accords de défense militaire avec les États-Unis. Le peuple sénégalais, dans sa majorité, nous savons accord yoy lan la Les États-Unis, en tout cas, veulent faire du Sénégal un Madame Sen ben point bi xamé moy point bu piloter toutes les opérations militaires qui mu fasiyene dans le continent africain. Dans une époque bi beaucoup de pays commencent à découvrir des ressources stratégiques qui intéressent les États-Unis compagnie y' a beaucoup de compagnies qui travaillent dans le pétrole les États-Unis ont un intérêt extraordinaire sur le pétrole et rappelez-vous fële ci Irak donc fële ci Irak Les États-Unis ont di envahir l'invasion de l'Irak sous le fallacieux prétexte des armes à destruction massive on sait fait le fàttaliku de Colin Powell seen fen Bush ak ay Nous avons Dick Cheney seen i Rumsfeld ñoom Condoleezza Rice ñëpp l' administration dans son ensemble ak même devant le conseil de sécurité des nations unies fan la il n'y avait pas eu d'armes de destruction massive en Irak sax on a redéfini toute la politique énergétique de l'Irak groupe mercenaires des sociétés militaires privées les SMP sociétés militaires privées ñoom ñoo fa ëppoon soldats américains yi te ñooñu ñoo ñëw di régler problème mu problème militaire yi sécuriser les les pipelines ba pare di exterminer tous ceux qui s'opposent à la à l'exploitation américaine groupe boobu mu ngi tudd Halliburton Halliburton ñu ngi fii Sénégal ils ont signé des contrats de défense ak seen ñoom ko des compagnies pétrolières yoo xam ne Macky Sall jox na leen ay contrats ils ont signé avec avec ces entreprises xam ngeen ni ab États-Unis ay entreprise am fu ñu dem signer contrat suñu fa signer contrat rek dañuy dañuy dañuy àndaale tamit di leen di défendre ndax ñoom ils sécurisent seen ay seen ay investissement et ñooñu nag ils sont prêts à mettre le feu dans ce pays là Haliburton, fële ci Irak ñoom capacité bu ñu am armée américaine sax amuñu ko ñoom ñoo gën a les GIs li wax ni ñi xam ñu xam bu baax américains xam nañ loolu c' est comme su ma joxe exemple ci France c' est comme ma joxe exemple la légion étrangère la légion étrangère est mieux entraînée que l'armée française c'est un corps d'élite bi nga étrangers les gens de l'est les africains ñoo fa bokk Ils ay des opérations extrêmement graves. ils peuvent taler de boobu si besoin se fait sentir Je bëgg vous dire que les États-Unis signé un accord de défense avec le Sénégal ils sont là au Sénégal muy ben. secondo Halliburton bi en train de ñoo Irak loolu vous dem internet di nga ils ont signé des contrats de défense avec Sénégal entreprises ici au Sénégal ils sont basés fille au Sénégal Ils de Rufisque donc euh, ces deux problèmes là en même année 2013 le Sénégal a signé accord de défense les euh, États-Unis euh, la Russie l'USS, de signé un accord de défense avec la Gambie tout proche suñu donc pour dégager. Euh, mbir yi ndax mbir yi dafa bëri bëri na lu xew donc oui Blackwater tu as entièrement raison Babacar Sadikh entièrement raison donc pour dire que euh, milice privée la bi nga xam ne seen benn cuirasse bi ñu benn bateau nekk na ci large côte sénégalaise yi pendant des mois te gisuma kenn wax si donc euh, Mamadou Badiane que les États-Unis sont un pays religieux absolument pas les États-Unis ont été construits par des maçons même George Washington même Abraham Lincoln c'était des francs-maçons aujourd'hui dans le Capitole avec la statue de la liberté c'est des symboles maçonniques dans le congrès américain et même la maison blanche tabax bi pour ko xam dara symbolisme maçonnique les États-Unis c'est une construction purement maçonnique c'est les maçons qui ont créé la révolution américaine de 1779 je vais dire 1776 donc 1789 taxaw avec constitution les grands rédacteurs sax la déclaration ñi ñi bind ñëpp 4-5 euh, e c'était des francs-maçons God we trust bi euh, God bobu du God il faut live sur la sur sur sur les organisations occultes euh, ndax God we trust ñun dañ ko léral Norvo Ordus ko bi ba def pyramide bi ak ba paré def ci sen année bobu nga xamné moy année bu am solo ñu wax 1776 année nak euh mais plus extérieur ba la légion elle est beaucoup plus entraînée la légion xam bu baax a baax un euh, entraînement mo gën tar entraînement régulière bu armée française corps bobu déjà y a beaucoup de restrictions ils n'ont pas le droit am ay famille do am jabar do am ay ils sont entraînés ils sont à des contrats defal des contrats trois ans renouvelables ils ont des identités multiples sanay entraînement ba Amazonie dama di dama ci xam dara bu baax a baax ndaxte dama ci am histoire bu ci dund donc fi à la Brima ak à la BA 160 recrutement yi def Sénégal fi koy caporal bi ko doon def c'est un caporal euh, filien euh, filien la sante un français ko doon def dama ko xam bu baax man je l'ai rencontré donc euh, sur la légion étrangère dama ko xam bu baax a baax a baax nga en en Côte d'Ivoire bañu waré récupérer bañu waré dindi foofu bagbo il y avait l'opération Licor, il y avait beaucoup d'opérations de l'armée française régulière, l'infanterie, qui est parmi des armées les mieux entraînées au monde. Parce que les armées armée, rek, dafa am ku nekk euh, les juifs ou Israël sal ».« sale, sale, euh, aviation moins dangereux donc aviation moins plus dangereux ci àdduna au-delà de cela euh, Grande-Bretagne force navale c'est une c'est une puissance navale euh, deuxième guerre mondiale sax lu ko rëcculoo ci ay assaut Hitler c' est sa force navale en réalité ak lu mu nekk île mais l' infanterie euh, France lañ jàpp ni mooy ci ci gën a taxaw maanaam ci trois ñi gën a taxaw ci monde bi la ci bokk. léegi nag euh, la légion étrangère nag est un corps d' élite corps bu super genre ay kuddoo lañ ñoom ils sont plus que des commandos ñoom ñooy commando commando yi donc Modou Badiane donc pour dire que les États-Unis les les américains États-Unis ñu ko les ko nous ko tabax ñu ko defar c'est les maçons te ba instant qui ma wax ak yow lobby yu faire a ngand franc damay exemples un ami di wax ak moom di wax ci David Rockefeller ak Rockefeller en 1973 par rapport rek euh, le choc pétrolier bi qui a été créé c'était pas un choc c'était pas lié au pays euh, OPEP l'OPEP a été créé en 1960 donc c'était pas lié à à à à l'OPEP c'était une décision purement euh, bancaire manam ni liggéey ci pétrole bi ñoo ko décidé woon et si ñoom dafa am kenn ku ñuy wax David Rockefeller ki nga xam ne moo nekkoon héritier dynastie Rockefeller ku gars yi xam la ma franc-maçon illuminati bu mag la idée wu ONU bi yeeg yëpp moom daf ci daf ci takk daf saf ci sàpp en juin 1900 euh, comment dire 1973 dafa def déclaration ci wax ne na gars yi préparé parce que y a beaucoup d' investissement yu pétrolier yi war a def te dafa xaalis bu bëri na gars yi préparé wu à ce qu'il y ait un problème quelques weer si crise bi donc la crise n'était pas fortuite elle n'était pas euh, hasardeuse donc David Rockefeller mon écon président lu ñuy wax la Chase ñuy wax la Chase Chase Manhattan banque américaine qui est actionnaire de la Fed la Federal Reserve en même temps qui est propriétaire d'une des le numéro un en tout cas pétrolier ñuy wax euh, Exxon Exxon gars yi xam nañ ko Sayer Ba ah kon yow mi nekk infanterie kon xam nga gars man j'ai été un légionnaire raté donc euh, man j'ai j'avais fait West Point école mon j'ai fait militaire là, je devais être un officier de l'armée di dawal un avion di di kon instant yi waroon naa palais palais Macky Sall <laughs> donc euh, mais il y na ma monde war militaire Je n'ai ma ci vision mais sincèrement je voulais vraiment ça vie dama je serais un soldat dans ma vie donc euh, pour revenir à ce que je disais en 2001 l'État tax ma euh, jarul jarul ni yagal ci que ndax complot du en 2001 que juste avant avant euh, crash de ces avions là euh, Wall Street spéculation même transaction elle a fait le double de ces transactions yi mu tàmm def ci jour madame accident bi elle était connue ndax ñaari compagnie yi nga xam ne ñoo ñoo door tour jumelles yi muy ñu sax United bi ak euh, comment dirais ak ben compagnie ban compagnie sax maa New York xaw New York Airlines bi ñaari compagnie yoyu à partir du 6 septembre le 10 les gens ont spéculé à la baisse ils ont spéculé sur ces sur ces sur ces titres li wax ni problème finance la y a eu même des experts une compagnie allemande bi pour récupérer ces disques yi ba ba immeuble effondré pour récupérer une transaction qui était récupérable soxna Aïcha may retande euh, George Washington John Adams bi John Adams franc-maçon la woon maçon Abraham Lincoln c'était des maçons Kane jërëjëf si leeral bi ils étaient tous maçons dëgg yàlla donc euh, Moussa Sam Diagne l'État du Sénégal a signé des accords et c'est grave tu sais que les Turcs American Airlines merci beaucoup Sona Aïcha les Turcs négocient une base militaire au Sénégal n'est-ce pas ils négocient les Chinois euh, veulent une base l'Afrique de l'Ouest et yàlla dafa def ça malheureusement Sénégal Le euh, le bi nga ne à l'entrée euh, de l'Afrique de l'Ouest n'était pas pour rien français tànn comme mu nekk capitale AOF c'était pas pour rien réforme yu ngand yëpp yu gars def Sénégal fait l'état, mais tant yi l'OTAN et Tchad on parle de multipartisme le multipartisme a été a été a été secrété à l'Élysée elle a été expérimenté en premier lieu Il a ko expérimenté sous Diouf donc fi mon moyen yàgg laboratoire tubaab yi lépp lu dox Sénégal dina d'or hors Sénégal donc lii moom lu doy waar la comprendre les nag ni jeu géopolitique yi ils veulent des bases militaires fi au Sénégal a bu de défense que la France a... accord militaire Macky mu ñëw pouvoir France njëkk dem signé waat woowaat leen kaay leen ñëwaat leen toog waat dafa doon naax rek waaye yéen moom kenn gënu leen fi et France pourtant musul dugg dans le conflit fii au sud musu si wax dëkk bu ñu attaqué woon sax France musu si wax soo seetloo Gambie kaaw Gambie ak Mali chaque fois ma wax ko xoolal kaa Gambie ak kaa Mali kaa yu leer la yoo daf lay leeral si accord de défense secrète du Sénégal signé ak France accord de yooyu à l' indépendance la dafa ay accord secret yu Sénégal signé Senghor moo ko signé lii maa ngi si def maa ngi si bind benn livre bi nga xam ne incha allah naa ko partagé ak ñëpp donc accord yooyu elle elle obligeait la France moom mooy seule maîtresse de la situation dans toutes les zones coloniales dans ces dans les treize républiques maanaam treize républiques yëpp moom mooy seule maîtresse de la situation moo tax problème Mali ba mu amee loolu les Maliens dañu baalu ñu ko dañu mere parce que les Maliens ont ont ont demandé l'aide du Sénégal ñun Sénégal ñu nekk di di yéexantu yóbbu ñu benn troupe on a cherché du temps mais on n'a pas voulu intervenir Les français venus au Mali pour intervenir donc euh, yi euh, le Sénégal a une daw responsabilité en tant que pays frère parce que ñu mag Mali on a partagé la fédération la fédération du Mali ñu au Mali et donc on n'a pas réagi pourtant quand au Gambie le Sénégal n'a pas attendu l'accord de la France parce que la n'était pas une colonie française le Sénégal a pris sa responsabilité avec le Nigeria parce que problèmes de sécurité et surtout problème personnel par rapport à des challenges d'ordre économique et d'ordre sécuritaire par rapport à la Casamance je mu intervenir donc que live euh, sur les forces spéciales euh, qui sont ici au Sénégal euh, dans la crise ivoirienne li y a bëri ci force militaire yi fa nekkoon ñu euh, les agents de la SDES e ak des agents secrets de la DGSE des espions yi yu bëri ils avaient des des passés militaires parce que c'était des soldats ay soldats yi nga les soldats dañuy libérer soldats puis dugal leen DGSE ni ñëw di euh en Afrique côté vous dafa am livre bu am solo bi je vous le recommande moy livre John Perkins John Perkins a écrit un livre tout ko moy confession d'un assassin financier mom c'était un assassin financier muy wane fan lañu jaar président yëpp comment la ñuy njëkk andi ñoom assassin financier yi comment faire pour lebal le maximum état boobu mais lebal ko de manière à savoir que kii du mën a fay buñ ko lebalee ba xam ni mënoo fay stratégie boobu ba léegi France mu ngi koy def suñu dëkk yëpp dañu ko def buñ la lebalee ba xam ni mëntoo fay nga am problème mu dette pour mbiru ay rééchelonnement de la dette ak remise de la dette ak yëpp euh, moyen la pour récupérer yenn yenn parcelle de ton économie moyen tam pour am prééminence ci exploitation wu yenn ressources yi nga am muy pétrole muy muy or muy gaz muy muy uranium yi yëpp ces ressources yi xam dañ ko soxla tubaab dañ ko soxla donc euh, mbir yi lu jara lu jara bàyyi xel la donc euh, officier yu bari ci ñooñu ñu ngi fi actuellement à Dakar di opérer Ceux ñuy sol les ay culture yu forox di waxtaan nekk ay xarit ak kon di may teg ay il collecte le maximum d'informations, parce que nous sommes dans un monde bien xam c'est la guerre de l'information ils sont prêts à agir à chaque instant et nous, ñu avons des officiers français nous ñu des agents du Mossad maanaam mooy le corps d'espionnage espionnage israélien ils sont là au Sénégal espionnage israélien au Sénégal armée américaine au Sénégal corps CIA antennes des antennes des antennes qui sont là qui travaillent pour nous, qui leur font des rapports périodiques de la situation parce que gars ils savent ce qu'ils font Ils comment instrumentaliser un pays Ils comment déstabiliser un pays le cas de la Libye donc euh, Warner na rappeler le cas de la Libye ak instrumentalisé, ñu instrumentaliser euh, xeex bi war a c'était une fraction bu ndaw au Sénégal, il y a des agents de la SDES avec des agents de la DGC. Ils sont liquides à telle enseigne que s'ils avaient besoin de 1000 jeunes, 1000 chalets, ils ont fait que 10 000 francs par jour. Pendant un mois, l'armée, c'est une budget pour les Et ces jeunes-là auront juste un rôle à jouer. Si koñ yi nga xamé ñom ñoo Sénégal fi ces 5 boulevards yi ñom la Dakar Ils sont occupés à Dakar lii force politique yi xam nañ ko l'état xam na ko moo tax saa ñu waxee marche côté yooyu la gars yi def verrouiller sécuriser ko ba kenn doo am accès au centre ville ji nga foofu la gars yi taxaw taal fa ay pneu seen ay médias ñoom ñëw filmer leen wane carrément ne ah mbir mi kat euh, mbir mi ni la demee dëkk bi dañoo mer régime bi gars yi bëggatuñ ko il faut la défaire seen ay force militaire nag ñëw mën a agir dindi kooku teg fa seen benn marionnette ça a toujours été ainsi ni la mësa a demee aujourd'hui nag nous sommes dans une phase bi nga xam ne de 2001 jusqu'à 2076 les analyses géopolitiques que j'ai l'habitude de faire je l'ai soutenu dans un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Confession Sophie. donc euh, donc euh, dans cet ouvrage là il est clairement défini donc les enjeux géopolitiques qui nous guettent dans ce dans ce fin de fin d'ordre parce que ni qui sont en face ils ont un agenda un agenda clairement défini agenda bobo, ñoom fi comment y aller il le met chaque 300 ans ah, c'est mon c'est donc macha allah la donc Aliou travaille Je travaille hein? <laughs> <laughs> donc euh, mbir un état su ñu développement émergence dafa au-delà de l'aspect économique parce que l'économie tu sais l'économie euh, Ken Sark disait qu'avant avant 2030 les questions économiques du monde seront seront seront réglées il s'est trompé comme l'ensemble des économistes sax ñoom laa cette science de tâtonnement là qui n'est même pas une science Mon ouvrage je may waaj dans deux semaines maximum Inch'Allah. Euh, je le 27 Inshallah, je le dis instant yi live bi pour faire la présentation, la dédicace euh, de ce livre-là. Euh, ce premier chapitre, je montre déjà euh, une analyse géopolitique du monde, mais le chapitre 2 est destiné à mettre en exergue les errements de ce qu'on appelle la science économique, qui n'est d'ailleurs pas une science, c'est une discipline sociale, comme la sociologie, comme la géographie, donc qui n'est absolument pas scientifique, mais qui s'est arrogé le rôle scientifique pour ay ay copain Khadim mais c'est la triste réalité. Donc, quand on parle de ces enjeux économiques-là, euh, PIB, PIB il est insignifiant. En matière de PIB, le Sénégal c'est le Sénégal Le Sénégal nous ci PMA nous sommes dans les pays les moins avancés nous sommes dans les PMA nous sommes dans les PMA. Aujourd'hui, il y a une stratégie pour lutter contre la pauvreté. La stratégie n'est pas efficace. Donc, on distribue des, des, des bourses familiales. Euh, bourses familiales, j'ai eu l'occasion de voir, de gis naa rapport ARSD bu mu def en 2011 ak en 2013 sur la carte de la pauvreté avec la Banque mondiale sur la carte de la pauvreté il est dit que 46,7 de la population sénégalaise est pauvre donc si ko xoolee ba instant 2017 il y a plus de 55 de la population sénégalaise qui est pauvre ça signifie quoi ça signifie que bourse familial, yu Macky Sall distribué depuis 2013 amul donc impact sur la pauvreté donc la pauvreté elle a été très mal analysée muy bien wala les bonnes cibles n'ont pas été touchées et ñaar yëpp ma dama gis ñaar dafa amaale pour la simple bonne raison que dama gis ay enseignants ñi xam dañuy jàngale ay instituteurs euh, yi xam ne ils sont dañoo amaale si bourse familiale yi xam naa da ngeen ma retaan de da ngeen ne sawaay dafay wax lu ko neex des travailleurs là yi nekk dans la fonction publique yi xam ne dañoo amaale droit ñoom si bourse familiale yi ñoom ak seen doom et ñoom c'est des employés fonctionnaires qui travaillent qui ont des salaires pourquoi ñu joxe bourse familiale yooyu c'est parce que simplement ils ont la carte de l'APR c'est des c'est des gens de la paire donc la distribution de ces bourses familiales, déjà d'abord contrebande, elle n'est pas bonne. le, critère est très politique. Le critère qu'on doit impact sur le niveau de vie des populations, muy il bi amul impact sur le niveau de vie des populations Il y avait d'autres leviers économiques humains à a agir que taxaw dans l'air 100 euh, 000 francs par année mais peut-être dans les zones urbaines finies, c'est Dakar euh, wax dëgg la pauvreté ñoo la pauvreté ce qui est faux parce que le rapport disait que euh, Dakar est la ville bi la moins pauvre des autres villes ce qui est faux Dakar en matière de densité c'est la ville la plus forte Dakar c'est un mouroir insane donc euh, la densité par habitant des problèmes d'aménagement de territoire des problèmes de de vie d'évacuation de de, conduite mais Dakar Dakar est est est extrêmement banlieue, c'est gars Dakar Dakar centre n'est pas en région Dakar loolu ce wax bëgg a wax man ANSD yi enquête Cette enquête le critère le critère n'est pas bon le critère n'est pas bon pour la simple bonne raison que euh, Rabia ñu ngi le critère n'est pas bon pour la simple bonne raison que supposons ñu est déclaré pauvre toute personne aujourd'hui au Sénégal qui vit avec euh, en deçà de 700 francs CFA par jour 500 francs CFA par jour disons 1 dollar képp tu as 1 dollar par jour tu es pauvre donc on comptabilise ñi salaire primo on comptabilise euh, ils ont un salaire de 15 000 francs par mois 15 000 francs par mois moins 500 francs par jour nest ce pas donc euh, l'issue qu'on a defee c'est pas crédible et pas pertinent 500 francs à Dakar n'est pas la même chose que 500 francs à Tamba ou à Kaffrine parce que le niveau de vie dans la localité on ko en compte il se peut qu'avec 1000 francs à Dakar que je sois un pauvre que je ne vive pas bien mais qu'avec 1000 francs à Kermbarik, que je sois bien donc il euh, y a un problème d'harmonisation surtout d'actualisation des pensées des théories économiques yoo xam ne suñu élite si nous sommes nous gars qui koy sincèrement je trouve que c'est un ciy donc euh, mais donc je disais donc si vous familiale euh, c'est absolument insensé que nous wax l'horizon on va toucher 250 000 familles. Et que dans ces familles-là, je vois des gens qui sont des militaires. C'est des militaires. C'est des J'en vois des gens qui sont des fonctionnaires. D'autres, c'est des enseignants. D'autres, purement et simplement, sont des travailleurs, mais qui donnent des, des, des, bourses familiales à des jeunes. C'est des, des élèves qui sont là, qui ne sont pas dans le besoin. Donc, euh, euh, on doit le revoir et donc l'ensemble de de ce de ce mix là tu vois, l'économie, tu vois, le nous ñu imposé nak, li sama serigne doon wax légui ça Saer Saer mom wax deug yalla nako jël invité ci ben live pour mu exposer ñu euh, euh, ay xeex yu extraordinaire instant qui se font fi au niveau du Sénégal parce que le Sénégal aujourd'hui est très exposé waxuma à waxuma wax pétrole bi c'est pas le gaz qui est mon problème ni le pétrole heureusement le pétrole ça majoritairement offshore donc mu ngi si euh, bir océan bi et nous avons sax jumtukaay ñu ko mën ñu ko contrôler donc il euh, y a beaucoup de brouhaha mais xam ne yooyu moom xam mais dafa am ay ressources a stratégiques yoo xam dafa intéressé ñu bëri fi muy le thorium donc euh, le thorium C'est quelque chose euh, ndeysaan donc ah waaw Aliou Dia nuit je faisais la ronde de mes collègues secrétaire du club je suis tombé sur une carte d'un monsieur que je connaissais bien je préfère m'arrêter là. Il était sénégalais au service d'une puissance étrangère. Il y en a beaucoup. Il n'est pas le seul. La CIA est correspondante pour l'année déjà 2017. Il y a 80 correspondants de la CIA au Sénégal 80 yep, ñoom ñëpp c'est des Sénégalais Ils y a inquiéter les forces intérieures je me dis qu'il y a un nouveau DG de la police et qu'on parle problème problème euh, réseaux sociaux j'ai mal parce que fii y a des problèmes sécuritaires fii dans ce pays là yoo xam mais sincèrement nous suñu autorité dañu ko war lijjanti à commencer par la police qui est un corps très corrompu hier en revenant de Louga rek man gendarme ni ngi ma jàpp gendarme du bu truand bi xam ne ni samp lu ñuy woowee samp mooy ma jox ko xaalis jox ko 1000 francs maa ak ñoom Ababacar ñoo àndoon Ababacar mu ngi nii si bu may dégg <laughs> j'ai refusé parce que c'est entretenir la corruption en réalité je préfère ga testament ma fay 3000 wala 6000 sincèrement moo ma gënal ma lay jox 1000 francs nga sa poche c'est pas sérieux c'est pas cohérent c'est pas honnête et en le faisant j'encourage acte n'est-ce pas donc nous sommes ciblés nous sommes prisés et nous sommes euh, infiltrés il est établi meilleur exemple exemple Maison Blanche moo la Maison Blanche euh, le Mossad si un peu un temps un peu de temps, un temps, un FBI temps, CIA ne travaille pas parce que l'ensemble de ces communications sont directement acheminés sur Jérusalem. Directement. Donc pour dire que, euh, comme la Maison Blanche, États-Unis qui est le symbole de la toute-puissance, entre guillemets, ils ne sont pas tout puissants. Donc Trump, que euh, Macron, avec Macky Sall, c'est des agents qui travaillent pour ce qu'ils ne savent pas. Ils ont, ils ont, des, ils ont des chefs, ils ont des employeurs. C'est vrai que Trump est plus dans l'entreprise, c'est un cadre supérieur par rapport à Macky Sall nga c'est un c'est un c'est un voilà c'est un portier quoi c'est un technicien de surface menace même ñaar yëpp ñoo bokk employeur ak Macron employeur la gouvernance mondiale aujourd'hui elle est absolument dramatique elle est très grave super diabolique elle est pilotée par un club éminemment restreint bu boole ay banquiers extraordinaires ay hommes de médias ay ay hommes éminemment influents en tout cas qui influent qui sont capables d'attaquer un pays de saboter une monnaie taf taf décrédibiliser sa économie en moins de en moins de jours en moins d'une semaine il faut nous xam ko donc nous avons ñoo un travail. Euh, Maison Blanche en ce moment au Sénégal chaque fois il y exemple un exemple en de sécurité euh, Macky Sall téléphone téléphone am Puis orange l'a utilisé, puis orange l'a utilisé. ministre yu nekk ministre Monsieur premier ministre le premier ministre la Abdallah Dionne ma xam naa numéro sax orange la l'ensemble des autres ministres ils ay Tigo Expresso ñëpp numéro orange C'est ay mail ils utilisent ay mail ak ay Yahoo mais numéro orange ce qu'ils utilisent, di water. mais orange France am une possibilité d'utiliser ces données données message yu Macky sal di française français yi xam nañ ko exploité. ko exploiter mënuñ ko exploiter appel bu Macky Sall def ci téléphone on l'exploite ligne fixe yu ñuy échanger entre gouvernement bi yëpp ñoom ñëpp euh, France mu ngi koy xam la mooy extraordinaire nag mooy ngay liggéey ngay évoluer te fekk yow les affaires les plus extraordinaires de ton pays sax pas dans le secret elles sont exploitées la Chine l'a démontré avec l'Union africaine dafa tabaxal Union africaine siège pour 200 millions millions dollars li du sax xaalis dafa ñaaw sax 54 pays africains ñàkk jom mun ñu tabaxal seen bopp seen siège la Chine a offert ce siège là euh, de de presque 20 étages comme 10 étages 10 étages donc à l'Union africaine mais en en en il ba muy tabax affaire bi daf ko câblé waale euh, def lépp sur écoute machines yi ab euh, téléphones yi lépp dafa rek sur écoute l'ensemble des des, des, des, des, réunions et des conférences que les chefs d'État, les commissaires africains et les représentants des pays africains ont fait dans, dans bâtiments bâtiment ils se retrouvent disques durs exploités depuis depuis la Chine depuis Pékin donc la même chose moi je sais qu'au Grand Théâtre tous les bâtiments que font la Chine ils le font ils font cela les Français ils ont l'entretien parce que le palais est entretenu par Orange Franchement, a fi entretien bi en matière de réseau clip site yu ñoom Macky Sall ñoom Marème Faye sites, site mail lu ñu c'est rebasculé et c'est exploité que nous sommes sur haute surveillance en réalité On gars ba dama gis ni on l'a pas encore intégré dans dans la chose donc euh, Saherba oui absolument moi je pense que depuis longtemps ils sont sur écoute depuis longtemps et que donc et actuellement il y a un marché de l'information entre les États la Chine, l'Angleterre, la France, les États-Unis, ces pays développés-là comprennent qu'actuellement nous sommes dans une guerre euh, de l'information qui va ouvrir une guerre commerciale, une guerre monétaire. C'est la guerre des monnaies aujourd'hui. Cette guerre commerciale-là, entre l'URSS, entre pas, États-Unis, Union européenne, Chine, qui euh, le la véritable guerre elle est monétaire. loolu moom naa en profondeur si une live spécial bi xam ne parle parler que de la monnaie Alors, là, la y a salaay sur le système monétaire international aujourd'hui qui est existant actuellement on n'a plus de système monétaire. Actuellement, nous fonctionnons sur un régime de change flottant, basé sur absolument rien. Nos monnaies aujourd'hui ne sont, ne, sont, ne sont adossées à aucune valeur. Il n'y a pas de sous-jacent. Aboul Dara, la monnaie, fille actuellement, ben papier, le kit que ça. Kit, ben kit, bout de papier que ça. Sur CFA, euro, dollar, nous y Donc, ben, ben révolution, ben crise pour nous dina am. Cette crise bobu elle aura lieu siècle bi. Man man koy xayma 2076. Sama xaar la wax nak. Ci sama analyse bop je, peux me tromper. Je peux aussi avoir raison. Mais en tout cas, je sais que euh, l'année 2066 est une année bien. Depuis 1766, l'agenda était de 300 ans. Nous les sociétés, les, organisations occultes. Nous euh, cet agenda, chaque 300 ans, il y a le plan stratégique global, mais chaque 100 ans, on avons actualiser, réactualiser. Aujourd'hui, nous sommes ces derniers tournants ce qu'on appelle l'ordre mondial En 2060, il faut que déjà nous sommes en régime de change flottant Nous jógee déjà commence dans des crypto-monnaies euh, le contrôle sera totalement privé nous sommes nous serons des gars ils vont privatiser davantage la monnaie et privatisation boobu ay nit gérer une monnaie sans nga xam kat qui. gérer saa nga xam kii qui. Sous crypto-monnaie actuellement donc damay aurait KO, KO bitcoin le bitcoin le bitcoin bi instant rek euh, son concepteur kay xamuñ ndax nom d'emprunt la wala ben groupe de personnes etc. wala on ne sait pas personne ne sait en tout cas mu ngi dox et elle forme actuellement une bulle extraordinaire bi elle va péter d'ici peu euh, Ethereum l'Ethereum est en phase actuellement yek ñep ñu pas xam-xam instant qui ils vont investir dans ça le Bitcoin, donc c'est une c'est une chose qui a un avenir certain et sérieux donc euh, il faut nous comprendre le régime aujourd'hui il faut que les États-Unis ak yeneen dëkk yu xam ces régimes là d'ultralibéralisme doit être adossé à des crises sans crise crise boobu mooy genre carburant bi nga xam ne mooy encore un un un un élan à la à la locomotive économique pour gars ces crises là on les crée donc on les crée des gens sont passés de de de de leaders d'opinion à faiseurs d'opinion euh, Michel Collomb je pense bien qu'ils euh, ils l'ont lu Michel Collomb avec les médias mensonges avec les sept médias mensonges en tout cas euh, il faut que nous comprenions Que gars nous sommes dans une logique claire depuis 1760 pour lire Albert Pike ak ba muy wax ci année 1860 74 72 wax déjà qu'il faudra nous créer trois guerres mondiales sincèrement ku lire yaram wax na daw quoi dafa war le n'est-ce pas donc waouh waouh waaw euh, binet nekk bu point waouh Ponzi Ponzi est un grand triant, un grand financier on appelle effet Ponzi en économie mooy suul bukki suli bukki c'est-à-dire que euh, les nouveaux arrivants le système fi gars yi créé Moi, rek un genre tontine boobu nga xam ne da nga un tey je rek jox la xaalis bu bëri <laughs> c'est avec les nouveaux arrivants qu'on va régler les anciens arrivants quand il y aura plus de nouveaux arrivants le système va s'effondrer ce qu'on appelle un effet Ponzi donc euh, Soros est un expert bien nga qui a attaqué la euh, avec ce qu'on appelle les hedge funds donc euh, hedge funds le cas de la Grèce est un cas patent les hedge funds ont maquillé ont truqué les chiffres macroéconomiques de la Grèce pour permettre qu'on double dans l'Union européenne c'est bien eux aussi qui ont saboté attaqué la Grèce pour liquidé liquider ce qui s'est passé, on a, on a privatisé 44 entreprises. 44 entreprises ont privatisé en Grèce. Des ports, des aéroports, des compagnies électriques, des compagnies d'eau, des compagnies de téléphone. Le schéma était le même partout. Hein. En Angleterre, en années 80, années 80 comment 86, 83, 86, avec Thatcher, ce qui s'est passé. Elle a privatisé les sociétés d'eau, d'électricité de l'Angleterre, téléphone euh, sociétés de gaz, de pétrole, les pétroliers privatisés. Et ce sont des théories de Milton Friedman. Donc, c'est ces mêmes théories-là qu'on a appliquées au Sénégal avec les passes, les plans d'ajustement structurel. On a tout fait pour désengager l'État. L'État est le dara. Et ni jël li gën a ci li mu am jël ko ne da nga ko war a jaay mais fi ñu yëf fii dañu ne gars yi état téléphone dara donc pour dire que il nous faut nous préparer à ces guerres là yi nga actuellement commencé am et cette guerre-là, c'est la guerre de l'information. Et c'est la prochaine crise monétaire qui va avoir lieu. Cette crise-là, aujourd'hui, je vois beaucoup de pays, parce que si je regarde actuellement la course à l'or, je crois que beaucoup de pays insensés nous avons une course vers l'or. Hein. Les États-Unis, la Chine, déjà, la Chine, ça fait une course extraordinaire. les, la Russie, le Japon, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, tous ces pays-là, nous avons amassé des or. Parce que l'ancien système qui était là avant l'effondrement en 1971, c'est le système étalon or c'était un système dollar or avant un système dollar euh, or euh, émission monétaire bu une contrepartie euh, en or L'OLU, américain bi ñu truandee de niveau en en 1971 le président Nixon a levé la convertibilité dollar or parce que avec les accords de Bretton Woods il était stipulé que l'or sera sera la monnaie étalon avec le dollar donc 35 dollars une once d'or les américains utilisent la planche à billets ils ont beaucoup fabriqué de dollars sans contrepartie en or tas ce qu'on c'est bi et loolu da ngay gagné deux fois da ngay gagné lu la partout et da ngay obligé gars gagner ñu yor sa dollar et ñoo sa ay sa ay biens américaine donc ils ont boosté l'économie américaine entre 1945 et 1970 en tant que grand vainqueur de la guerre mondiale en 1971, ba gars commencé à réclamer l'équivalent en or des dollars qui dans la banque centrale américains yi aj convertibilité bi ne sax on convertit plus on va attaquer le dollar nangam nangam tek ay lay en 1973 le choc pétrolier a été créé ça, a été créé toute pièce comme le crash de 1929 le Wall Street ça a été créé li yëpp moom du ma si ñaar peut-être ku bëgg Wall Street ak ce qui s'est passé na xol Eustace Mullens donc, Eustace Moulin est un, auteur vraiment extraordinaire qui a fait plus de 30 ans de recherche à la bibliothèque de la, du Congrès américain avec des documents officiels, euh, du hall des choses. On va dire que c'est un complotiste, un conspirationniste, mais nous sommes dans le factuel, nous disons des faits, n'est-ce pas donc euh, en 76 mu a mujjee un accord de Jamaïque bien bi nga la convertibilité donc le système monétaire non la ne actuellement ni gis nga wax li nga bi 1976 li xam naa ni war nañu jàpp ni damay euh, constatation si ñoo ma jàpp rek mais dama ne avant 2076 beaucoup de choses vont se passer et lii moom naa ko defal live spécial loolu c'est promesse donc euh, le grand Mbeng euh, moo moo le docteur Mbeng sax laay wax qui est PhD donc macha allah moom xam naa naa ko naa ko jël benn ba suñu analyse géopolitique dafa mel ni maa ko moom ñoo bokk filière ah matière moi aussi je un je fais un PhD en géopolitique, donc business diplomatie du CDS, euh, voilà, le centre euh, d'études en diplomatie et stratégie, Paris, CDS Paris. Donc, euh, je pense bien qu'on va faire un Ben live sur ça, sur la géopolitique. Mais moi, je, veux beaucoup plus qu'on parle sur la géopolitique et la géomonnaie, n'est-ce pas La géomonnaie. Donc, la troisième guerre, elle, va se, elle se prépare, elle sera inévitable. penseur de nous la troisième guerre mondiale sera, sera, sera religieuse. la première, elle sera d'ordre euh, politique, la deuxième sera d'ordre racial, la troisième sera d'ordre religieuse. On, attribue Wahbini à Nostradamus. En tout cas, pour l'instant, les deux premières lui ont donné raison. La première était politique avec euh, le démantèlement du grand malade de l'Europe, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, que le gars il voulait démanteler et réorganiser l'Europe avec 14-18 pays bon, un autre économiste comme Fisher sauf qu'il ne avait na trois mois il avait menti quatre ans donc euh, en dehors de de ça euh, nous euh, était politique la deuxième était raciale il y avait une prétention à une race supérieure qui était la race voilà les les les nazis donc il y a eu beaucoup de désinformation de mensonges l'épurement des juifs, réunion des juifs, nous c'est des Européens, ça en réalité. Et c'est des juifs qui ont, qui ont fomenté ça, ils ont fait ça à Hitler. Donc, lui, il a benen débat Shlomo Sand il a écrit un livre sur euh, la vraie histoire en tout cas d'Israël donc c'est un grand mensonge pour nous et c'est vraiment amour. n'est-ce pas vraiment amour. mais la troisième guerre sera religieuse aujourd'hui on a posé tous les tous les plans pour pour mettre l'islam sur le banc des accusés et le gis musulmans yu bëri sont pas encore conscients l'islam aujourd'hui est sur le banc des accusés ñu ngi joxoon islam di ko teg baaraamu tuuma gis naa jamono bi ay jur yi sax xam ñu sax ñemeetuñu woote seen islam dañ koy nëbb kon ne yow xanaa islamiste nga mu non non duma islamiste et pourtant le suffixe iste pourtant suffixe bu leer c'est quelqu'un qui est adepte de quelque chose soo nekkee c'est un socialiste c'est c'est un adepte du social du courant socialiste du du du socialisme mooy la doctrine du social Bonnet, la race arienne, oui, arienne, tu as entièrement raison. Bonnet, c'est un libéralisme. Moi, qui il est dans, dans, le libéral. Il est adepte de la doctrine libérale. Donc, euh, euh, n'est-ce pas Donc, il est maintenant. Il est maintenant. Nostradamus, waouh, c'est là. Il ne se peut que je ne lui donne pas raison. Je ne dis pas qu'il a tort aussi. Donc, euh, manière que dans un juste milieu, en tant qu'intellectuel. Euh, de me réfuter, de m'accepter tamit parce que je euh, ma accepter quelque chose qui est scientifiquement et raisonnablement irréfutable Je ne réfute tamit qui est par les arguments et par des preuves totalement réfutable et donc dans les deux cas je ne peux pas le faire je ne peux je peux pas adhérer à ce qu'il dit je ne peux pas réfuter ce qu'il a dit en tout cas je sais que deux guerres mondiales se sont produites dans ce monde là je sais que Albert Pike disait cela en 1874 il faut nous créer trois guerres mondiales pour que ceci ne ni delloo deux deux qui comme n'importe kooku mooy Lucifer moom loolu moo ko moom moo dans moral et dogme soo demee ko fa donc euh, euh, la guerre économique nous la vivons Sahel nous vivons carrément une guerre économique soo actuellement les sanctions par rapport aux autres pays c'est des sanctions économiques c'est des guerres commerciales avec l'acier avec beaucoup de choses ñu ngi koy suivre actuellement dans les médias la guerre monétaire actuellement elle se poursuit les gens sont en train de défendre leur monnaie dans les bourses dans des dans des marchés financiers donc euh, la révolution intellectuelle mais c'est ce qu'il nous faut lii moom Alioune Sylla lii moom wax deug yalla sincèrement maintenant la première souveraineté qu'on doit essayer de chercher c'est la souveraineté intellectuelle c'est la souveraineté intellectuelle on doit essayer de la recouvrer nous devons être libres libres par nous-mêmes même de penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes fi beaucoup d'auteurs et beaucoup d'Africains n'osent pas penser par eux-mêmes ko si waxal bala mo bala mo deugal lim wax sax foog mu wax na la lim wax ni diw moko wax diw le plus souvent donc toi su waxee dara c'est vrai Jacques Attali bo waxee ben ben affaire li ñëpp ay d'accord ouh Jacques Attali moom guerrier la te Attali c'est un c'est un faussaire c'est un c'est un benn faussaire là c'est un maître chanteur donc bi un africain bo waxee dara gars yi duñu ko gaaw a nangu de donc euh, yalla na yàlla defal tawfiq en tout cas man j'ai duré sax donc man li ma li ma gënoon a bëgg accès sax suñu waxtaan tay on l'a pas fait nous étions beaucoup plus dans la dimension euh, espionnage, intelligence, intelligence, euh, intelligence sécuritaire, intelligence économique, parce que c'est en réalité. Aujourd'hui, l'intelligence économique, elle est centrale dans l'analyse politique. Madame Diap, nous sommes en retard par rapport à cela, parce que l'intelligence économique aujourd'hui est au centre de toutes les décisions européennes de Sauf actuellement la États-Unis la France la Suède le Japon le mais quand l'État quand le président sort pour des beneen mais il sort avec des chefs d'entreprise il sort avec plus de 100 chefs d'entreprise il xam euh, pour négocier les marchés n'est-ce pas il sort pour négocier des marchés pour ces entreprises Nous sommes sont dans des logiques purement euh, service public privé et logique B logique B, elle n'est pas euh, productrice en tout cas de xéewal n'est-ce pas déjà nous n'avons pas des entreprises il faut les créer il faut il faut répudier le système colonial là nous xam imposé. imposer parce que système colonial moo moo imposé pays africains l'en, bu l'en défendre, dara nous on fera tout pour vous l'en ko andil il on doit refuser n'est-ce pas on doit refuser donc euh, euh, Chomsky c'est c'est maa ngi lay ziar bu baax di ziar ñoom Binet euh, Bëlëb Ndaw le prochain on va le faire si si semaine bi xanaa nous sommes une néocolonie Alim Sela, tu as trouvé le tu as trouvé le terme chaque fois man damay wax gars actuellement nous subir le colonialisme je fait subir le néocolonialisme avec les néocolonies actuellement nous sommes dans un élan de colonialisme c'est-à-dire que c'est les neurones des dirigeants africains qui gars colonisés. donc gars neurones gars n'est-ce pas donc euh, Ndiaye <laughs> <laughs> wallaay ndeysaan ah macha allah ji nga yéen yéen a ko rendre yéen rendre le intéressant parce que on doit on doit le faire donc euh, Sayer Ba yow moom prépare toi yow dañu war a waxtaan waaw dañu war a waxtaan Mr Hannibal ah sa sëriñ bu mag baa ngi nii yéen ki may sama sëriñ nag xoolee ko bu baax Hannibal kii moom virus bi mooy borom virus bi day saaga nag dafay saaga de mu ngi nii nag <laughs> xaritu DG police la mais ziar naa la bu baax Hannibal Euh, de leen ziare ñëpp on on essaie xaw a rek mais bon euh, tel le 12 peut-être d'ici le 17 on va le faire semaine bien semaine dans la semaine inchallah on va faire euh, euh donc une bien live ou baisse. donc mais la diplomatie économique est au centre des choses il, nous faut l'intégrer actuellement notre diplomatie aujourd'hui elle est archaïque déjà nous avons une diplomatie molle parce que nous avons des accords de diplomatie avec la France sur chaque position pour, le Sénégal bi jël Il faut d'abord l'Élysée pour xam quelle est la position de la France avant mon muy la euh, position de lii bokk na ci accord France signé avec Sénégal Je koy wax ne gars yi dafa am benn affaire bi nga xam ne euh, dañ ko a xel ambassade France au Sénégal L'ambassade de la France est un ambassadeur très puissant et très fort chaque deux mois maximum trois mois il organise des banquets Il dîner organisés. dîners dîner de grands officiers et généraux de l'armée ils sont conviés euh, de grands hommes d'affaires sénégalais ils sont conviés des hommes politiques sénégalais ils sont conviés des agents de l'État du gouvernement Madame, de grands fonctionnaires ils y sont conviés Nous avons bokk clientèle ambassadeur du Sénégal ambassadeur de la France au Sénégal et c'est grave que quand l'ambassadeur a un pouvoir extraordinaire toute la crème avec l'élite dirigeante mu mën leen di convaincre ñëpp benn chaque mois euh, waxtaan ak ñoom avec des espions aguerris des espions parce que les agents de la DGSE les agents de la SDES e les agents de l'espionnage secret de la de de ministère de la coopération ils travaillent avec l'ambassade de la France ils soutiennent des informations et les débats ne sont pas du tout euh, hasardeux c'est des débats hyper calculés ils font les rapports après jox ko France quand un ambassadeur se permet d'avoir tout ce poids-là, l'ambassadeur français, que c'est nous dans les colonies, dans les anciennes colonies, dans tous les autres pays respectueux, l'ambassadeur de la France, bu les États-Unis il y a des yu muy ñemee def fii ak yenn débat yu muy a posé ak question soulever l'ambassadeur de la France aux États-Unis n'ose pas poser ces questions-là sincèrement pour France CFA je ne suis pas d'accord avec toi Waouh. mais Mohamed Ngob, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi sur le franc CFA Je naa nga wax ma la nga d'accord parce que tu ngi laal nag sama sujet sama sama sama sama mon ah sama le franc CFA je ma intéressé lépp tu sais que ma thèse ça c'est le franc CFA le concerné donc euh, sur euh, sur la viabilité des des monnaies après les monnaies classiques les monnaies IDA, les su dee la donc euh, lan nga d'accord sur le franc CFA j'aimerais bien nous yeggalee loolu le ñu tëj live bi Bank, bank si tu as entièrement raison non on va le faire sur la diplomatie économique incha sur la diplomatie économique temps y' a un y' a un un un un diplomate sénégalais tudd il a fait un livre excellent il parle de la diplomatie économique le cas du Sénégal il a été plus de 30 ans ambassadeur du Sénégal il a fait beaucoup de pays c'est un diplomate formé par l'ENA euh, il, est, voilà, il est vraiment diplômé des universités américaines et européennes. Euh, PhD de Harvard. Il a vraiment il a un background pour, pour, sur ces questions-là. Et il s'est senti vraiment, la diplomatie économique n'est pas du tout prise en compte dans la conception des, des, politiques publiques. Et même au niveau des, des, des, de nos chancelleries, euh, des bureaux des affaires économiques, le bureau économique, de donc euh, amul ay ngandi ay ngandi de diplomate ay économiste diplomate économique donc euh, waaw waaw waaw Aïcha tu as raison yow man xama invité xama invité Mohamed Ngom parce qu'il me dit qu'il n'est pas d'accord sur la question du CFA il est bien L'air à nous sur quel point ben aspect là d'accord le CFA est une monnaie coloniale je ne trouve même pas que c'est une monnaie c'est pas une monnaie c'est une subdivision du franc français franc français qui est disparu ça léegi dernièrement. avec l'euro le franc français a disparu en 1999 mais bizarrement par un par un miracle assez extraordinaire. Allô ah. alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, chef. ah c'est mohamed nous ngi lay ziar bu Bah, bah, ziar bu baax mais mais mang les lay déglu parce que wax ben affaire bu am solo sur le français CFA. Donc, si, si, si. Euh, qui nous intéresse beaucoup, As Marshall, As Marshall, c'est un grand militant, un, un, ñoom Hannibal ñëpp le front anti CFA sama leen fi gis fi gars yi man sa bopp sama sa frère la je suis foncièrement contre le CFA donc bëgg ko nag jox la la parole nga wax ñu pourquoi tu n'es pas d'accord waaw waaw waaw en fait man lima ma moy mooy avant ñuy xalaat est ce que war nañ fi mën a CFA bi wala déet li ñu war a njëkk quelle alternative au franc fa mm. quelle alternative au franc fa est-ce que dañuy xalaat am une monnaie nationale wala une monnaie africaine une monnaie africaine ñaar yooyu kese lañu mën a am pour mën pour mu mën a am une alternative solide au franc CFA ñaar yooyu man ci li ma gis. Mm. te une monnaie africaine c'est une utopie man franchement imaginer wu ma ci sama xel les états africains mos a booloo bés ci àdduna jàpp ma ne mën na nekk. Mm. une monnaie nationale. mais pourquoi pourquoi pourquoi pour non déjà avant de parler d'une union au niveau continental il y a un travail à faire sur le plan national Nous, déjà au plan national nous ne sommes pas unis sur le plan national à l'intérieur de nos micro-États nous nous entretuons. Mm. donc c'est impossible de il y a un travail à faire sur le plan personnel d'abord avant de parler euh, avant de parler d'une union sur le plan continental quoi sur mm, hein. ce plan-là, nous avons lamentablement échoué. Aujourd'hui, dans tous les pays africains, ou par exemple ouest-africains, que je maîtrise le plus, mm-hmm. à l'intérieur de chacun de ces États-là, il y a une rébellion qui essaie à chaque fois de se séparer du pouvoir. je ne sais pas s'il faut les appeler des poutistes ou des séparatistes. Mm-hmm. À l'intérieur de chacun des pays ouest-africains. Donc, est-ce que les mm-hmm. États te une monnaie nationale aussi bu japp mëna mëna nek a te ñaari alternative yo ñoo mëna nek une monnaie nationale mënu nek parce que dawa abord un pays qui a une balance une balance commerciale déficitaire à plus de je ne sais 2000 milliards je ne sais pas quelque chose comme ça. mënu xalat am une monnaie nationale. te tay jé ni une monnaie nationale cela ne signifie pas forcément amorcer notre développement tey jii nii Gambie mo ngi am une monnaie nationale fa lu ko jëmee. et les exemples se multiplient quoi. donc France CFA bi déjà déjà ak lu ko c'est une monnaie stable parce que depuis dévaluation ba tey c'est resté intact donc c'est une monnaie qui euh, attire les investisseurs gisoon c'est problématique gisoon c'est problématique d'avoir une monnaie qui est stable malgré un environnement mondial qui est dynamique gisoon une monnaie bi nga le monde mu ngi bouger mu ngi bouger mais du moment où dégraisse, moi je pense que c'est assez positif au moment où nous une économie. dégressée. Non, si vous dégraissez non il n'y a même pas il y a même pas deux semaines nous avons subi une dévaluation on va appeler cette dévaluation, ça des dépréciations chaque fois que la que l'euro chaque fois que l'euro mhm. euh, se déprécie face au dollar. directement in fine dafay impacter sur le français, parce que nous sommes arrimés avec des chaînes avec cet euro là. ok donc l'information, moom léegi ah, information tu l'as pas. Donc, sur monétaire, effectivement, cette monétaire actuellement, elle est intimement liée au sort de l'euro parce que nous avons une parité fixe avec l'euro. Chaque fois que l'euro va, va s'apprécier, effectivement, ça, hum. va, ça va bien aller, mais chaque fois que l'euro tombe, nous, nous avons des problèmes et nous le subissons par conséquence de beaucoup sur l'économie. C'est problématique d'avoir une monnaie qui est arrimée à des États qui sont déjà développés. Dans la logique de l'Europe, avec une monnaie hum. forte, logique boobu c'est pas une logique des pays africains. ñun nous hmm. sommes des pays qui cherchent des croissances de deux chiffres suñu sañoon instant ñoom ay douze pour cent ay dix pour cent. Hmm. en France instant yi dëkk yooyu ñoom ils cherchent des croissances de deux pour cent maximum la ñoom c'est des hmm. pays yoo xam ne qui cherchent pas de croissance. donc ñoom ñi nga xam ne utuñu croissance ñu ut croissance euh, ñaari objectif jaamarloo yooyu est-ce que war nañu mun am benn benn monétaire ñu mag européens mais du moment où c'est une monnaie pour ñun ak suñu environnement Avec toutes les. Qu'appelles-tu stable Stable par rapport à qui ou par rapport à quoi Par rapport à nous, par rapport à son économie, C'est une monnaie qui attire les gens. Non. Mais attirer les investisseurs, est-ce que ça développe une économie une économie, ça... au contraire, elle doit, elle doit prendre un envol national. Vous devez être étrangers nous sommes sur l'économie, Nous avons la mhm. possibilité d'investir. Parce effectivement, le CFA attire les investisseurs. Parce que parmi mhm. les principes du CFA, il y a le principe euh, de la libre transférabilité des capitaux, qui fait que mhm. tout, capital qui, vient au, Sénégal ou dans la zone franc, elle est vraiment, mhm. elle est vraiment en sécurité. Et donc, il faut favoriser le capital étranger. Quand on a des chiffres, actuellement mhm. au Sénégal, au Sénégal, euh, 81% de notre économie est entre les mains d'étrangers. Nous, Sénégalais, nous Banque, il y a 24 banques actuellement. 23 000, nous Entreprises, il y dans le télécom, dans, dans, dans, dans, dans le fer, dans les services dans l'assurance. assurance su bëri ngay dégg ay filiales la ñun moomuñ parce que effectivement le CFA attire des investisseurs gisoo ni dañoo a renverser am une économie bi nga parce que en France ñun moomuñu fa dara de soo demee seet am euh, mm-hmm. entreprise sénégalaise yi France. France y en a pas deux ou trois mm. mais il y a plus de 500 entreprises françaises dans la zone du Il y a problème mm-hmm. par rapport à ça. si wala ou non, non? c'est clair mais en fait je ne suis pas dans cette dans genre ce cet afrocentrisme là moi, je suis contre quoi la présence des puissances étrangères ici qui sont économie par rapport à leurs entreprises et tout ça moi, je ne trouve pas ça très négatif il est vrai que hmm. tous les pays qui se sont développés il est vrai que il est vrai que tous les pays qui se sont développés ont commencé par s'enfermer dans un premier temps développer cette industrie au plan sur le plan personnel comme par exemple États-Unis non le demain, loolu Sénégal ñun foo ñun foosee nañu loolu noonu parce que déjà nous sommes ouverts loolu noonu dëgg mais ak lu mënti am mhm. état entreprise yi multinationales yi fi bëri nii nii nii par exemple ñuy wax ne dañoo sécuriser suñu suñu économie multinationales yooyu noonu nekkuñu fi pour di régresser dañoo nekk pour pour di développer wu et pour lu muy gën di développer wu ñun aussi dafa am luñ doo xamante ne dañ ko ci profiter quoi. Mhm. amuñu tey jii nii France mhm. waaw. li ko gars yi di gisee man France hmm? amul benn intérêt wu di tere développement wu développement wu développement wu Sénégal wala développement wu leneen. tey jii banque yi noonu am non je ne pense pas. les états xam nga les états n'ont pas d'amis. les états ont des intérêts. des intérêts permanents si. donc des intérêts. si l'intérêt de la France. l'intérêt de hmm. la France. Hmm. c'est pas notre développement. pour suñu développement boobu ñu ak France on a un compagnonnage bi nga xam ne xam nga Dakar kañ la ko français yi créé. tuddee ko Dakar. c'était en mille huit cent cinquante sept. la ñu créé la la ñu tuddee la ville Dakar Dakar. Mm-hmm. mille huit cent cinquante sept ba léegi français yi ñu ngi fi. Mm-hmm. lépp luy port ñu mm-hmm. moom ko entreprise yëpp ñu moom ko. en réalité lan la jural ñu Sénégal lan la ñu avancé la nous n'avons pas avancé. absolument pas dëkk nag. dëkk dépendre ci benn nit wala ci kenn dafa mel ni nga yor sa kër yow dépend xaadi kenn sa benn copain moo lay joxel añ ak est ce que c'est normal sa biir kër sa biir kër yow du yoon ah du yoon du yoon na waar de yow sama sëriñ Anibal mu ngi mu ngi mu ngi kaas de sama sëriñ Anibal bi ñu bi ñuy waxtaan ci ngénte Ousmane bëggoon naa la ci interpeller trop mais ak nit yi noonu mooy c'est vrai c'est vrai si si si si mais <laughs> macha allah macha allah mais nag xaaral andi kenn ku moom ku contre ces femmes te mu wax toogale bul dem. <laughs> ok maa ngi déglu <laughs> Rabi yaa ngi sax nee na la France asphyxie sur notre économie te elle a entièrement raison. dinaa ñëw léegi benn brèche sur le CFA. ok maa ngi dinaa andi benn brèche bu ndaw benn CFA avant may andi benn invité incha allah. ok maa ngi doon gis ci bind. waaw. la révolution la si si dëggéen. waaw le 27 laa koy lancé incha allah. le 27 27 27 septembre incha allah. mais reste yow àll juste gis na gis na fee Inch'Allah. Oui, ñëwaat da ngay ñëwaat léegi. waaw dafa ce qu'il veut dire euh, dafa gis moom deux éventualités euh, l'éventualité de la monnaie euh, africaine ak une monnaie unique nationale donc c'est vrai que en premier niveau sur la monnaie africaine il y a problème parce que instant les critères on ne on l'a pas respecté déjà on a des échéanciers on xam ne dañoo primo on a une ambition de ce qu'on appelle la monnaie CEDEAO horizon 2020 donc on doit avoir une monnaie communautaire et monnaie boobu elle se fera avec l'agrégation du CFA avec des autres pays membres de la CDAO qui, sont, qui n'ont pas le CFA. Ce sera le Ghana, euh, Nigeria, euh, Guinée, Conakry, Sierra Leone, Libéria, etc. Il y a un problème, parce que, le Nigeria, ils ne veulent pas actuellement, ils ont une souplesse par rapport à la politique économique et surtout à la politique monétaire qu'ils utilisent de, manière très bonne, ça en réalité, euh, ils seront amputés. Il y a des pays comme la Sierra Leone, la Gambie, actuellement, la Guinée, euh, qui n'ont pas encore satisfait l'ensemble des critères. Déjà, on a repoussé, le, on l'a repoussé à cinq fois. Euh, Donc, cette monnaie CDAO-là, euh, problème actuellement man xam naa 2020 du taxaw yàggoon naa ko wax it gars yi gars yi 2020 du taxaw parce que président yi xam ko doon taxawal vous avez suivi vous avez suivi euh, mu tëdd euh, Macky Sall Daw, wala daa dik, la dikk moom gisul lu bon ci sefa. et que sincèrement su économiste yi xamee luñ ko mën a luñ ko mën a luñ ko mën conseiller nag suñ ko waxee lu leer la moo ci baaxul il va voir comment y comment y sortir donc un président bi xam ne qui est signataire d'une monnaie CEDEAO unique en 2020 su waxee loolu sur le CFA il y a un problème le président Alassane Ouattara s'est prononcé à la conférence de ministres passé le CFA est une excellente monnaie et gën xam il a été directeur à la banque centrale il a été gouverneur de la banque centrale il a géré le fonds monétaire euh, euh, le FMI pour la zone Afrique ne la gisul monnaie bu le CFA et pays il y dans la monnaie unique kon il y a il y a problème n'est-ce pas muy Ben, y a une initiative africaine vous avez lu le traité d'Abuja. Le traité d'Abuja est un traité qui a été signé en 1991. Defna Live pour expliquer un peu la teneur géopolitique de ce traité-là, qui a prévu ce qu'on appelle des CA, les communautés économiques africaines, n'est-ce pas Qui a prévu la création de FMA, le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine, qui a prévu des géants africains ils mettre en place avant d'aller vers une monnaie unique africaine. Et nous, il y avait cinq zones en Afrique, la zone UMA, la zone CDAO, la zone Afrique centrale, elles ne sont pas 5 elles sont 7 ou 8, 8. La zone SADEC, la zone Afrique du Sud, la zone, euh, comment dirais-je, la zone île, dis-moi les grandes zones économiques. Zone bu nekk dafa d'abord sa monnaie unique dans sa zone, après nous agréger cinq zones Il s'est avéré que cinq zones elles ne marchent pas. La zone UMA déjà Fly a commencé la zone UMA elle est restée elle est restée calée parce qu'il y a une rivalité entre le Maroc et l'Algérie ñaar y yi deux qui moo l'intégration économique elle n'est pas passée C'est quand même si problème Casamance Sénégal sax Algérie de de takk Algérie de dafa le MFDC gars yi gars donc proximité bu Sénégal avec euh, le Maroc l'Algérie doit Algérie de avec le MFDC c'est une histoire parenthèse peut-être bien affaire mais en tout cas la zone humaine n'a pas fonctionné et ils n'ont toujours pas une monnaie le Maroc a sa monnaie qui est le dirham euh, la Tunisie a sa monnaie bataille, qui est le dinar, le dinar tunisien. Donc euh, les monnaies sont restées frutolo. Mais quand même, euh, malgré que l'horizon, nous la monnaie unique, même si c'est une utopie pour moi, et c'est pas, je ne me dire parce qu'on a des préalables encore réglés, on a des problèmes d'infrastructure. D'abord, là, on partage monnaie, on partage une monnaie parce qu'on a des intérêts commerciaux, on échange commercialement. Actuellement, l'échange intra-africain est très faible. Elle tourne autour de 10% donc euh, justifier une monnaie unique actuellement donc il nous faut dynamiser ces échanges là Nous devons échanger il nous faut avoir des infrastructures que le déplacement entre zones africaines soit facile parce que le transport des marchandises aujourd'hui l'essentiel du, du, transport de marchandises en Afrique elle se fait par voie maritime donc on a un problème de route qu'on doit régler et il y a des institutions qui sont là. La BAD est là, la, B, la, BOAD, la, Banque Ouest-Africaine de Développement est là. Il y a beaucoup d'institutions qui sont là, qui doivent financer les infrastructures ici en Afrique. Nous, Sénégal, nous, waxuma sax ak benn dëkk suñu il y a des problèmes de de de de liaison entre capital régional. et là, c'est problématique il y a des problèmes liés à l'énergie pour avoir une bonne économie il va falloir produire pour produire il faut avoir l'énergie quand même donc euh, il y a des enjeux sur la corruption, sur la gouvernance, sur l'énergie, sur les infrastructures, sur le, secteur réel, madame, les échanges de, de, de, de, marchandises, sur la création, en tout cas, de géants africains, madame, des entreprises africaines. Il y a le marché africain, pas des Français, des entreprises françaises, des entreprises américaines. donc il y a des préalables qui ont été jàpp naa ni ñoo jiitu ab une monnaie africaine nonobstant ce que je wax man bien euh, accord ma si sur sur presque tous les plans parce que effectivement lu qui wax lu wax donc c'est un peu fataliste donc euh, zone franc France CFA bi c'est pas diable il y a des pays qui appartenaient à la zone franc qui ont abandonné je peux citer le Maroc d'abord hein, le Maroc le Maroc faisait partie du franc CFA franc CFA la ils ont ils ont quitté le franc CFA ils ont créé recréé le dirham et pour actuellement ça va ça va euh, on on veut on doit sortir du franc CFA. Et pour sortir du franc CFA, il faut sortir de la zone franc en réalité. Donc euh, le franc est mort en France. Demain, rappeler c'est que le franc CFA a été créé moo ñu mag ñun moo mag état le franc CFA moo mag état donc li mag état yi rek wax dëgg yàlla nag état yi mën ñu ko ilif moo mag état yi moo Sénégal <laughs> moo mag Côte d'Ivoire état 1960 <laughs> le franc CFA est ngi 1945 moo ñu mag appelé la sagar <laughs> <laughs> donc euh, le franc CFA mon euh, les états africains sa création Ben état africain impliqué impliqués au c'est une volonté purement colonialiste et l'État qu'on ni créé on le sait on xoolee les quatre principes du CFA on comprend directement pourquoi a créé franc CFA et les principes là ils n'ont pas bougé n'est-ce pas donc euh, la libre transférabilité la libre convertibilité la partie fixe moy la centralisation des changes quatre principes elles ont une histoire par rapport à la colonisation loolu moom xam ni ah loolu foo mo defal ko ben live sax léegi fàttali demain suñu bëggee ma def une live euh, juste sur le français CFA inshallah. mo la ma khadim di wax legui ni khadim c'est mon professeur euh, attitré c'est mon c'est mon assistant moi c'est mon assistant donc euh, assistant bu xarit ko xarit la moom tamit li ma déggee est ce ci def ben live on va le faire ko inshallah. Donc, demain, a un live uniquement sur le CFA. On va rappeler l'histoire du franc CFA, les problèmes du franc CFA, et surtout une éventualité. Parce qu'on peut, on peut le faire. Les Arimash, qu'on change de nom, pour moi, ça revient au même. Pour moi, il y a des problèmes beaucoup plus sérieux dans le CFA. Le problème du système de couverture, actuellement, moi, les problème que je bien, moi, mettre. Le problème que je vais traiter dans mon livre que j'ai intitulé La révolution de l'argent. Donc, euh, demain, ça dépend ci gars minuit que defaat minuit rek fek xalé teud ñu instant heure bi il faut mu nek affaire bu mag ñi xale nelaw mooy ay wa GEM ak way ñu ñak fari ñu yëpp dem donc euh, n'est-ce pas je pense bien demain à minuit euh, ah, demain minuit c'est bon donc euh, Inch'Allah. allah plus non ma ko wax on va essayer de d'assurer c'est c'est l'échange entre les deux zones le problème majeur Waouh, as martial c'est quelque chose de très grave mais mais lolu c'est pas la France Madame, sur le franc CFA il y a ces choses Il y a ñun il créé choses, il y a des choses qui dafa am donc euh, le cloisonnement monétaire qui existe entre la zone centrale et la zone Afrique de l'Ouest a été sur la demande de l'Afrique centrale c'est le gouverneur de la BAC qui a demandé que nos deux zones là ne soient plus convertibles mais nos deux zones étaient convertibles la monnaie était convertible. Mais ils ont demandé à une convertibilité, c'était en 1993. Donc, on a toute l'histoire par rapport à ça, ce qui s'est passé, Inch'Allah. Donc, euh, la France a déjà travaillé sur ça. Mourbadian, euh, le Saherwa, ministre Sénégal, Inch'Allah. La France a déjà travaillé sur ça. Na, na, na, si vous donne ce mail, je envoyé un rapport, c'est le Sénat français en 2013. Mon côté, euh, l'Afrique notre avenir tu te rends compte l'Afrique notre avenir rapport c'est un rapport qui est disponible sur le site du Sénat le Sénat de France ils ont ils ont fait en 503 ou 504 pages des des des parlementaires ont réfléchi sur les rapports France avec l'Afrique, à comment les moderniser à la africain ce que la France doit faire gars ils sont dans la prospective ils pensent même sur demain Nous ne fait di wax tey tey rek donc euh, la politique apolitique apolitique oui pourquoi pas suba suñu defee CFA après, après nous programmer sur la crise euh, argentine avec euh, la crise de la Turquie parce que nous dit di c'est lié à un système monétaire bien aujourd'hui qui est décadent. Rabia, on peut sortir du CFA, mais il faut plutôt penser le comment s'en sortir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, dans le livre là, je propose une solution. Donc, je donne une solution avec ce que j'appelle le copar. Donc, euh, il faut qu'on en sorte haut et fort. On doit sortir haut par rapport à cette monnaie-là. Au début, ce ne sera pas facile parce que scénario, on a eu des scénarios naturels. Donc, ce ne sera pas facile. Mais, euh, mbir mi lépp ñun ñu 6 ans quoi. 6 ans pour que la stabilité bi parce que les deux trois les trois premières années normalement warul mën a dafa la sacrifice dafa laaj lu bëree bëri li nga il faut que ce état est pare pour def ko population tamit ñu ñu préparer leen ba pare tàggat leen pour ñu mën koo donc euh, macha allah mais mais loolu dafa am solo donc suba incha euh, ñu ñu dóor ko mu daanu incha rabbi sur le CFA exactement donc comme ça ñu gën a andi waxam ndax le franc Mom, ah suñu tur bi sax tur bi sax dafa garaaw franc le franc franc mom, si franc sa bàyyee ko woon. Et ça suffit même pas à France. Histoire, ça par rapport à la prison. On avait emprisonné un roi de France. ko dafa il a été France le roi Jean euh, Johannes. <laughs> On on nous après demain Inch'Allah. donc euh, Abou Cissé oui le livre le 27 n'a publié 100 page Inch'Allah, présentation à ak je vais le faire avec euh, le mouvement non au français. CFA on va le faire ensemble Inch'Allah. donc di leen ziar bu baax a baax teew teewaay bi c'était pas évident à cette heure là incha allah donc mais nag yàlla na yàlla defal tawféex dañuy bëgg rek di partager waxtaan képp ko am tam lu muy wax te mu ñëw mais ñoom Sayer moom Sayer Ba moom ak ñoom Mbeng yéen yéen ñi moom après dañuy waxtaan après incha allah il faut ngeen ñëw tamit partager par rapport ak li ngeen parce que vous avez intégré les coopérations yi xam baax na tamit ngeen laaj ñu biir ñu tam ñu gën a am ay outils incha allah lu jëmale kanam Sénégal donc euh, yàlla na yàlla defal tawféex yi ñëpp yàlla na yàlla defal yiw defal ñu jàmm Aziz ñu ngi lay ziar bu baax a baax soxna Aïcha coach ah sama coach sama yow Aïcha maa ngi ñëw léegi man si faree xam sa diine donc ñu réglé suñu ay suñu ay mbir foofu dafa am na fi ay mbir ñu fa réglé dama ne ko sama paree live laa fay ñëw donc euh, di nuyu ñëpp yéen ñëpp euh, maam Sane maam Sène ñoom Mamadou Badiane Mamadou Badiane yow tu as vraiment trop bien participé ñoom Alioune Silla macha allah yéen ñëpp yàlla na yàlla fay leen yiw ñoom moomu Aliou Diatta ziar nañ so Rabia Rabia très très content yow souvent, souvent on doit ko kooku yaa wax ci walu débat CFA bi il faut que nous participer inshallah comme ça échange rek ñu fi mom kenn amul la prétention de la connaissance et surtout kenn amul le mot de la connaissance donc c'est Aliou Cissé sama c'est ah sama sëriñ mom mu ngi noonu kii moi may ñaanal nag waaw moo euh, sans waa <laughs> mais content na ci yéen Sayer Ba donc je vous souhaite ñep une excellente soirée. waaw waaw mais waa Brésil li ñu delloo ziar si donc euh, di leen nuyu bu baax a baax di leen wax leen ñu fas si ñaan incha allah yal yàlla wattuñu yàlla na yàlla aar Sénégal yàlla na yàlla aar Afrique bi yëpp yal na yàlla aar àdduna bi yëpp ndax monde bi ni daal macha allah noonu la demee ñun ñëpp ñoo far sëñ Mohamed waaw waaw ñoo ñoo suba préparé suba nag suba minuit waaw live bi yow kese yaa ko waral nag incha allah donc euh, as martial as martial maa ngi kontaan yow euh, un homme engagé nii. sur tout ce qui touche le panafricanisme le CFA donte nag moom waa waa kii waa Manchester là, quoi kese moo yàq <laughs> El Hadj Mbengue yow on va se parler après na yow gis naa sa demande bi après dañuy waxtaan parler, Inch'Allah. donc euh, comme ça ñu xool comment faire quelque chose parce que yow tu dois on doit on doit extraire le maximum de connaissances et d'informations sur yow tu dois donner au peuple sénégalais Li live yi ñu koy def en wolof parce que nous, ñu bëri ñoo amuñu chance dem dëkku tubaab bi wala dem si école tubaab bi jàng te dañoo bokk si dëkk bi war a xam li fi xew et donc moo nous devons di def ci suñu temps chaque chaque semaine di ci bàyyi dara pour partager li as tout bi ñu xam wala information ñu am pour nit yi gën ko bàyyi xel donc yàlla na yàlla def defal ñu tawfiq incha allah donc wa axiri daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh